Tu sais, on dit souvent la France n'a pas de ressources naturelles, n'a rien et tout, c'est vrai, mais attention, ils ont quelque chose. Ils ont. Euh, ils n'ont rien. Ils ils n'ont rien. Ils n'ont mal <laughs> ils défendent le C'est leur. Euh, c'est leur main-d'œuvre, pardon, leur. Euh, leur euh, leur technologie on va dire que les gens ils ont besoin dans le monde bu ñu la defaralee dara rek nga nga nga kii waaw français moom defar moom mën ko c'est pour ça que leurs produit est beaucoup euh, beaucoup machin par les gens mis à part ça beaucoup bëgguma dara si ñoom man dara si ñoom et by the way Johannes ñëwaat na avant que Johannes ñëwaat là, on va ati woon ko sax quoi tu vois wax ci waa Mali un petit peu waa Mali ñu ngi vraiment Dylan ziar comment on appelle ça Dylan euh, euh, comment on appelle ça ouais tous les Maliens tous les Maliens on pense fort à vous on est avec vous à 400% tous les Peuls on est avec vous aussi la, population Peul aussi on est avec vous à 400% tenez bon voilà et euh, voilà quoi perdez pas espoir et surtout, euh, ouais, quoi, euh, je voulais dire, Johannes, je dis juste ça avant de, reprendre, c'est assez triste quand même ce qui s'est passé, je voulais le dire avant, de l'oublier, à tous les peuls qui sont sur mes, mes, mon Facebook, qui sont mes amis, qui sont mes contacts, euh, voilà, ñu l'aimons et puis nous l'aimons je suis avec vous à 400 000 tu vois donc voilà ñun ñoo far ñoo bokk ñoo bokk voilà ñoo bokk Afrique ñoo bokk voilà tous les Peuls c'est mes frères à tous les Poulards tous les tous les tous les Torodo tous mes frères tous les tout couleurs et tout on est à 400% avec vous on vous supporte et euh, courage et puis il euh, faut se défendre faut se défendre faut se défendre ça ne veut pas dire aller attaquer les gens mais faut se défendre faut se protéger pour pas subir des exactions parce que du on nit le attaquer hein il la ray ray say ay doom rey say ay xam nga nga tok japp ci ñamul rek voilà il faut se protéger voilà et puis une deuxième chose que je voulais dire tubaab bi ñoo nekk ci gannaaw toujours yàgg naa leen ko wax yàgg naa leen wax te lu africain di subir français yi la yàgg naa leen ko wax ñom la ñoo nek ci gannaaw lolu yeb bëgg jaxase africain lepp suñu choono gi yeb ci aduna lepp lu ñu mënti dund gaay ñoo ñu ko teg ñoom rek la ñoy lijjanti yeb ñun suñu suñu suñu problème dëgg suñu problème Yo, Yohannes une petite minute rek après je te reprends suñu problème dëgg suñu souci deg, deg. mis à part gars yi di wax non le problème de l'Africain c'est l'Africain lui-même man gëmuma lolu de lolu du ma ko mun wax du ma ko mës wax du caagan du deug de c'est une part de vérité aussi mais man j'aime pas tergiverser là-dessus le problème de l'Africain man pour man dama ko yag di wax te lolu dama ko yag di gëm c'est le tubaab le nasaraan lu la laa wax ci dolli français bi moy suñu problème dëggantaan bu ngeen comprendre loolu rek di ngeen comprendre ni en fait ñii ñooñu ñu téye ñii moom foog ñu raag ak ñoom dañuy wax ne non dañuy négocier ak ñoom négocier duñu ñii duñu mës a bàyyi ci A ak ci ci ci ci ci ci B duñu mës a baay dégg nga amul négocier tubaab bi gis nga booy négocier ak moom su waay da lay mujjee rey nga dee mu jàll dem si yoonam ñii tant que raaguñu ak ñoom un jour ou l'autre duñ ci génn duñ ñu mës a bàyyi. nen ñu rey jusqu'au dernier loolu moom ma xamal leen ko yàgg naa leen ko wax ba man damay bañ di radical na nga xam yii bu fi indi guerre bul wax affaire yooyu tu vois donc euh, suwaay lu leer laa leen wax français yi tant que raagu leen ak ñoom duñ leen bàyyi parce qu'ils auront pas de pitié envers vous voilà loolu moom def leen ko seen xel yi seen maam yi naka lañ def ak ñoom seen maam yi dañoo raag de tu vois dañoo raag ak ñoom quoi donc euh, ñoom xam leen ni ñoom ñoo suñu coono ñoo toog suñu bopp yi toog suñu maañ yi ñoo toog ñu dënn yi ñoom ñoo waral suñu dirigeant yi def li ñuy def nii yëpp ñoom la ñoo nekk ci gannaaw ah, mun nga ma wax ne non dirigeant yee doomaraam kërëb kërëb whatever mais tubaab yi ñoo nekk ci gannaaw ñoom ñoo leen jàngal li ñuy doomaraamee wala ñoom ñoo leen ñuy poussé ñuy doomaraam ñu gën a toroxal ñun ñoom rek la du keneen ku dul ñoom voilà yow mi nak di wax ne non le malheur de l'Africain c'est l'Africain lui-même nañu bàyyi toi, bi tubaab bi def ñu dara yow ça ça te concerne man du sama gis-gis sama gis-gis ak sama propre analyse mo mané ñi ñom ñoo nekk ci gannaaw bép africain fu mu amé trouble ci gannaaw ñom la africain fu mu amé choono ci gannaaw ñom la donc le seule solution africain lu mu ci mëna gënné moy mooy ak gayan xawma nak ma ban ngeen bëgg bu dé raag physically la il faut que ngeen daf ko il faut que am ñu faut am sacrifice foog nga africain mom faté sacrifice wala moo bàyyi sacrifice quoi en fait man pour man loolu quoi dañu xamatul luy sacrifice pour mën ci guen mais tant que sacrifice amul ñu jaay suñu bakkan ngir ñom ñu bàyyi ñu aduna ak alaaxira duñu dem on n'a plus le sens du sacrifice donc faut réati ré ré réétablir le sens du sacrifice ya ngi dégg tegaat ko cax xam nga gaay nango nangoo génnee bi tag ak mom bët ak bët ko sa nangam ne ko nag ci bagn bagnou mako ci gis nga suñu maam yi avant ceddo yi dañu génnee sen xeej génnee seen i fas war ko jëflanteeg ñoom Faidherbe xeex ak ñom mu jaral leen ñu tour ci sen bakkan ñu ray leen par milliers ñu ray leen par milliers qui a gagné celui qui a gagné a gagné mais au moins ils nous ont permis aujourd'hui d'être libres sans ça xamna naa dina doon gën a graaw mais gaay bi ñu xeex ñun nak ñoy génération wala suñu génération bi mo génération bo xam gaay gars yi bëgguñu xeex bëgguñu xeex dañuy tàppet ay ragal lañu ba pare bëgg yëfu tubaab yi mais tubaab bi il va te il pas avoir pitié de toi lépp lu baax dina ko jël jëlee ko sa dëkk bi yóbbu ko yóbbu ko dëkkam lépp lu baax Afrique dina ko jël par force yóbbu ko dëkkam te su demee ba affaire yi bëgg a cool bëgg koo sonal ah bëgg koo sonal xam nga nu muy def day yónnee ay ay nit ñu ñëw massacrer leen yéen yëpp xam nga rey leen ci ay maladie ci ay vaccin wala ci ay guerre xam nga wala jaxase leen comme pël yeeg dogon yi ni ñu leen di def nii ñii def nañ ko Rwanda Tutsi yeeg Hutu yi ñoom la bi enquête yi demee dix ans après la ñu def enquête ci la xam ne militaire français yi ñoo nekkoon ci gannaaw lii dem leen def seen recherche si loolu ngeen xam ni gars yi ils sont fait au moins plus de cent waaye des millions de morts laa lay wax ni au Rwanda sans pitié sans pitié amuñu sax regret loolu ngeen foog ne ils vont vous épargner vous ils vont pas vous épargner hein. ils vont vous massacrer jusqu'au dernier lii man maa ko su len ko waxul aussi xam naa xam ngeen ko dafu leen jën a jàppale mu ngeen gisee waa ji seen gaa gaa yi ñoom ni ñuy defee ak ni ñuy defee nii bu ngeen leen xoolee rek ngeen xam ne ñii ils sont sans pitié voilà ils sont dans des délires ba nga xamante ni ils ont plus de compassion ils sont dans un délire ba nga xamante xam nga da dem ba un moment donné Johannes c'est fini ah da ngeen dem ba un moment donné ils sont accro à l'adrénaline gis nga l'adrénaline tu en deviens accro c'est-à-dire dañuy dem ba accro à la violence accro à une montée de dans leur sang ça leur c'est comme une drogue ça devient comme une drogue ils sont des dem ba dañuy saf nit massacre ko rey ko leur renseignez-vous sur les gens qui sont accro à l'adrénaline ils ont tout souvent besoin d'action ça arrive à beaucoup de flics hein. beaucoup de flics en France la bâcle tout machin ils deviennent violents parce que tous les jours il faut qu'ils utilisent la violence parce que ils sont devenus accro à l'adrénaline faut que nous violenter il faut que nous règnent il faut que nous massacrer pour nous une am satisfaction quoi dañuy dem ba dañ si dañuy sax ah ñoo xamanteni ni bu ñu demee dañuy dem ba bu ñu am rapport sexuel dañuy foog ñu étrangler la personne wala dóor ko wala massacrer ko pour mën a yëg seen bopp sexuellement ça arrive ça c'est des c'est des trucs réels et et vous croyez que ça existe pas chez les militaires bien sûr ça existe chez les militaires ah rawatina nasaraan si ils ont en plus ñoom dañu am benn mentalité boo xamante ni vous les nègres vous êtes des sous-hommes straight up vous êtes pas des humains li ñu leen def rek ñoom pour ñoom yàlla di leen ko baal parce que yéen ñu ngeen ay nit. That's what they, how they see the world, quoi, tu vois. Donc, et puis, il y a des forces occultes qui sont derrière, qui les encouragent à faire ce genre de trucs. D'accord Donc, euh, là, Donc, nous sommes vraiment... Euh, massa coono pël yi euh, di leen jaale et puis euh, population malien bi aussi nous ñëpp Dogon et Peul ñun nous ñu ngi et puis di leen wax ni il faut que la paix revienne entre ces deux communautés entre ces deux deux ethnies il faut que la paix revienne parce que ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble longtemps qu'on vit ensemble et il n'y a jamais eu ces histoires là d'accord euh, li Bougon nañ ko sax xewal Sénégal Bougon nañ ko indi Sénégal avec ce con de Macky Sall là hein? ils ont commencé à créer des tensions comme ça mais heureusement que les Sénégalais sont assez intelligents pour pas se laisser euh, euh, embrigader dans ce genre de piège voilà donc lila la bëggoon wax rek quoi ñu vraiment man mangi sen côté man sama xarit yep la plupart ay peul la ñu en plus tu vois puis man dam sama côté yaay moy lolu sama côté euh, manam pap sama sama sama ay frère ay moitié peul lañ donc sama ay frère ni ma bokk ak ndey ak baay ma fa yi ma bokk ben bay euh ay ay sen yaay peul la donc euh, man j'ai des frères alpulaar donc voilà donc je peux pas me me me me me constituer euh, voilà donc je peux que m'indigner et puis di len siyaare di leen voilà Dylan leen la force est avec euh, euh, vous Dylan voilà Dylan voilà on vous supporte on est avec vous voilà on est ensemble on est ensemble nous nu demain on est ensemble du courage ak quel point nga xamante ni pël la Mali na xëy on est en courage on est euh, courage xam soyez plus fort que ça et ne rentrez pas dans le jeu soyez plus intelligent de l'émotion où on cherche à se venger etc etc d'accord donc euh, la rek quoi il faut que réveiller ngeen xam France mon nekk ci gannaaw lii may wax du bruit, ñu bëri bëgguñu Bon, dégg boo ñu non non mais c'est que boy, non France non tubaab yi non suñu dirigeants yi la ñoom ñoo bon suñu dirigeants yi des fois ils ont pas le choix tubaab yi ñoo leen di seere boo leen defee lii ñu rey leen dañ leen rey gars yi dañ lay kii dañ lay rey ñoom dañuy tapet des fois dañ koy ay gangster lañu gars yi gis un jour tegal naa leen benn vidéo Jacques Attali mu nekk ci benn plateau télé benn économiste nekk foofu di tararale di bëgg dévoiler ay secret mu xool ko ni ba mu yàgg ne ko ni waa ji waa ji ne teg noppi xam nu mu demee mu lay leer ni Jacques Attali c'est pas n'importe qui de c'est <laughs> gars yi dañ ko ragal de mooy France Jacques Attali mooy fal du folli président yi c'est pas les votes wala affaire demee noonu quoi faut se réveiller un peu faut se réveiller un peu le monde est dirigé par des forces occultes ñoo xamante ni tu les vois pas sur le terrain mais ils sont derrière Hein, les gouvernements, les ministres sont choisis par des gens. Il y a un tu sais, ils font même pas partie du gouvernement. Billahi wallahi talai. Donc voilà, après à vous de voir. Je l'ai dit plein de fois ici. J'ai fait des lives où je vous ai expliqué que c'est spirituel. As pas, euh, on n'a pas à se battre, à battre avec la chair, mais avec des forces occultes spirituelles. Yo xamanteni ñoo leen gëna fort. Té ñooñu bo maîtriser wul côté bobu do leen mënal tous. Té pourtant à cause de ces forces-là sur le terrain physiquement di ray, di mélanger di def li massacrer populations di manipuler d'autres gens pour qu'ils viennent massacrer euh, pour qu'ils se massacrent entre eux c'est ce qu'ils ont toujours fait donc euh, ci quoi Johannes c'était juste une parenthèse vite fait voilà Johannes excuse-moi hein. fallait que j'en parle La désolé Johannes Je vais une petite euh, dégg naa dégg naa li nga wax li nga wax lu am solo la de. mu toll ni daal Afrique daal mooy loolu booy. yàgg yàgg ñu bëri yàgg nañ ko wax ne Afrique dafa soxlaa dëkk li ñu li ñu li ñu am ni moom mooy état état central. Ah, hmm. lépp benn point moo koy diriger loolu yëpp c'est c'est de la fausse politique. pour man de ah, ethnie yu nekk dañoo war a am seen dëkk. dëkk hmm. boobu ñu boole ko mu doon benn dëkk. loolu la ñuy wax état fédéral loolu la ñu soxlaa mhm. loolu la ñu soxlaa dañu nit dañoo war a am droit exprimer seen bopp pour seen futur wan de wan de comme que loolu amul dañ ñu forcer république ba pare ñu am état central mhm. ah, pas pas état décentralisé wante état central loolu moo tax lu mel am parce que état central mënul surveiller un vaste territoire mu mel ni Mali hmm. ah mu munul am contrôle melni ni Mali. exemple mu ngi nii rek mu ngi rek Sénégal ngi ni 90% économie ak infrastructure Sénégal mu ngi nekk entre Dakar et Thiès. c'est pas possible ça. waaw li si des ils doivent regarder comment ils se débrouillent da ngay gis ño xamni dañuy jógee dëkk ba ñëw Dakar pour souffrir. n'importe lu tax parce que parce parce parce que état gouvernement bi parce que état c'est le peuple mais gouvernement yi ñoom ñoo ñoom incapable. Mhm. waaw ñoom ñoo mënul. non ñoom ñoo ah, loolu tapettes la ñu ah, je les vois comme des tapettes quoi il n'y en a pas un qui peut mhm. être coupable. là c'est incroyable moi je comprends pas. Mané, je me rappelle euh, août 1958 place de l'obélisque Waljo Ndiaye il na defoon na fa discours discours bi boo ko seetee YouTube di nga ko gis sax YouTube. Ah, te wax na lu leer nañ ñun Afrique balaa mu bu buggee indépendance dafa indépendance totale la war a am. Mm. kenn waru ko wax nu mu war a gérer économie wam. kenn waru ko wax nu mu war a gérer politique am. ah ça c'est clair. man nag fi mu toll ni loolu la te boo am na am na beneen documentation boo xam ne ñu ngi ko def si Afrique histoire Mamadou Dia loolu tamit c'est à recommander gars yi seet seetaan leen ko di ngeen gën a comprendre lu bëri. comme par exemple euh, chambre du commerce premier directeur chambre du commerce. arab mm. français la te lu mu wax foofu li mu wax li mu wax si vidéo bi. c'est mm. très grave mu ne moom intérêt France moo ko moo ko moo ko jiitu. que intérêt intérêt ñeneen ñi. te kooku mm. hmm? c'est ça qui est extraordinaire parce que. Ça me rappelle justement l'émission que j'ai partagée il y a deux jours, là, où euh, le gars, il explique carrément qu'on n'a jamais eu notre indépendance, quoi, en fait, que c'est une leurre, que... Pas, du coup, expliquer clairement, quoi. Gars, en plus, sous l'accord de Senghor et de Momo Dia, Momo Dia, bon, qui a dû... Euh, euh l'accord que Senghor proposait, il faut que nous nous céder justement à une fausse colonie, euh, à une fausse comment ça s'appelle indépendance, pardon, madame décolonisation, indépendance quoi, une fausse indépendance. Mounango, en fait, il n'y a jamais eu d'indépendance. En fait, c'est juste euh, De Gaulle moo am benn accord bu mu signé avec Senghor ñu nangu loolu loolu mooy dox ni tey jii ba quoi tu vois. donc c'est euh, ne si bio biographie Mamadou Diaw bind na ko wax na ko mu ne mu ngi woon Tambacounda jamono boobu mu ngi woon Tambacounda mu gis ay camion yu bëri ñuy dem ci frontière Guinée. léegi nag mu arrêté capitaine boobu mu nekk yéen loo leen fi def mu ne ah loolu du sa problème yaa ngi dégg léegi nag mu mu mu ne mu ne Sénégal le Sénégal est pays souverain mu hmm. arrêté camions yi contrôlé camions yi mu ngi feesoon del ay armement wala loolu te camion yooyu ñu ngi amoon demoon direction Fouta yaa ngi dégg direction Fouta Djallon pour xam naa pour armer woon benn groupe pël coup d'état contre Sékou Touré parce que Sékou Touré moom moom dafa dàqoon français yi. Ah nee indépendance wala dara. ah ouais. c'est notre problème beaucoup beaucoup y croient qu'en fait on est on est on est indépendant que le Sénégal est un pays de droit un pays libre hein, un pays bon à la là là là là aujourd'hui ou hier là je crois ils ont attrapé le le le le collectif euh, France Dégage. et les ont mis en mm-hmm. prison je pense qu'aujourd'hui ils les ont déférés parce qu'ils ont mmh. fait, ont manifesté, tout simplement. Une simple manifestation pacifique. Ils n'étaient même pas cinq, je crois. Ils les ont attrapés mmh. en prison et puis là, ils vont les déférer. Parce qu'ils venaient, ils disaient, au champ dégage, France dégage, quoi. Ah, man non, non, noonu ma ma jëy nit yi nga xam ne dañ foog ne loolu loolu amul dafa fekk ñoom tamit jànguñu histoire eh da ngay boo boo ci histoire européenne, rek da nga koy imposé loi waaw euh, euh, boo demee si Gaulois yi ba si ñem ñeneen seen yi sax ñi ñi bañoon ñoom ñoo nekkoon allemand yi loolu moo tax ñu leen oowee woon ay sauvage ah ñoom kese bañoon te ñoom ñoom ñoom ñoo poussé ba ñoom ñoo poussé sax ba romain yi déclin l'empire romain ñoom ñoo ko poussé waaw loolu il faut il faut il faut ñu ci gëstu tuuti si histoire nga foog ne nit bu la dalay jox soi-disant indépendance jox la benn benn xaalis boo xam ne moom moom mi moom mooy imprimer xaalis ba pare mu ne la tu es indépendant loolu ay ay ay. Ah ben, ah ben, en fait, ah. ce que tu dis là, c'est que l'histoire se répète, quoi, quelque part. Ah. C'est C'est comme dire à ton fils, oui, euh, maintenant tu es grand, tu es indépendant, mais maman hmm. eh c'est ça situation lañ nekk wan ko il faut il faut ñu am programme il faut il faut ambitieux engagé ah, par exemple ah, ah, étude scientifique ak recherche scientifique loolu am solo la mm, mm, mm, décentraliser décentraliser décentraliser lu solo Ah, may mm, ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy daan seen doole moom mooy baykat yi sàmbkat yi ndaxte nu mu munti doon doon du bureaucrate mooy jox lekk ñam ñam dañ koy bay dañ koy yar waaw ñoom lañu ñu war a jox seen ndukkeel bu ñu leen joxee seen ndukkeel dëkk dëkk avancé mais suñu leen joxulee dara ñooñu dañuy bayyi tool yi ñëw si biir grande ville bi ñëw nag toog eh. léegi nag bu bi day ñu ñu am ñu ndax triste quoi en tout cas mooy loolu quoi donc euh, li li ñu wax la ba quoi mais gars yi xam nañ après je sais pas s'ils font exprès ou pas mais en tout cas on est en guerre ce gars on est en guerre on est en guerre depuis longtemps nit ku ñuul du tey lañ ko jugal biñ ko yàggee jugal yàgg c'est pas aujourd'hui faut que les gens ils se réveillent là un petit peu sachez que vous êtes en guerre permanent même si y a impérialisme dafa y am gars yi ñu ngi ñu wax un deux Nous ñuy waaw Russie yi wala chinois mais Russie et chinois yi bu ñëwee si Afrique seen intérêt Ouais. Hein? ñoom seen intérêt tax ñu ngi ñu ngi ñu may ñu ñu ngi soi-disant dañu may arène de sport bu Pikine ba ñu ngi ko may Sénégal. may fan waay. li nga wax ni ça m'a fait penser à à à quelque chose que j'avais constaté je me disais mais comment ça se fait qu'ils sont tous en train de faire confiance à Vladimir Poutine il l'appelle comme un sauveur des cas voilà il sauve rien sauver sauver l'Afrique et tout gars ils font appel à lui comme un sauveur hein, mais c'est extraordinaire bon c'est vrai que il est contre les occidentaux un peu pour voilà quoi bon mais en même temps c'est un impérialiste soit gars il faut une peu importe que ce soit russe chinois ou arabe mon pote ils vont pas vous laisser, ils vont vous bouffer. Même si au début, ils vont vous aider, même si au début, ils vont faire semblant d'être vos alliés, viendra tôt ou tard où ils vont vous toyer, ils vont vous chop comme Vladimir Poutine. Il va tous vous manger. Quand il aura mis sur ce que les Occidentaux ont pris avant lui, mais il va faire comme les Occidentaux. Ils vont même être pires, ça se trouve. L'air là. Eh bien, bien sûr loolu moo tax bale passé bi nga defee sa sa life bi affaire extraterrestre gis nga gis nga gis nga bu extraterrestre amee de ah. ah. di façon di façon biñ ko waxee. nga foog ne ñooñ dañuy bouger ay années de lumière de. cette année lumière moom mooy Alpha Centauri te foofu moom ñaari étoile ñoo fa nekk ce qui veut dire bu amee benn planète bu fa nekk boo xam ne dund nga fa. Ah. nekkul dund bu développé wu ni ñun à cause radiation ñaari jant. radiation moom mooy lool. Oh. yaa ngi dégg micro ondes gamma ray ak eh, ah yeneen ak ah yeneen loolu la jant di di joxe. Uh-huh. waaw ñaari jant planète bu fa planète bu lu am luy dund du yam ni doomu cette année de lumière est exclue ñu dem ba vingt trente quarante peut-être cinquante années lumière ñu am jant planète bu vaisseau spatial ñoom duñ ñëw ngir dimbali ñu. ah d'accord. gis gis gis nga Madye am na loo xam ne dama ko xalaatoon de. Hmm. ma ne peut-être loolu noonu la africain yi war a commencer di di gëstu. moom mooy xam sa bopp. mooy gëm sa bopp. waay soo xamulee sa bopp mu mënuloo gëm sa bopp nga teg sa yaakaar si keneen. dëgg la waaw naa ko wax la c'est vrai de dëgg la. te gars yi dañoo yàgg teg seen yaakaar si keneen wala leneen. nañu commencé tek yakar suñu bop suñu yakaré suñu bop ñu mun a demal suñu bopp ndaxte xale xale dafay dafa gëm bopam lool motax muy jox muy commencé di dox de la mais dans ces cas-là qu'on cesse qu'on cesse alors dans ces si on si on rentre dans ce truc-là qu'on cesse carrément de consommer autre que local oui consommation locale est primordiale pour une économie tu arrêtes tout. Tu arrêtes d'acheter tes, pantalons Zara, tes, jeans Gucci ou je sais pas quoi, tes montres, je sais pas quoi. Tu arrêtes tout cette connerie-là. Les poulots c'est pas fabriqué chez toi par un artisan de chez toi. Tu ne le mets pas sur toi et tu ne économie économie loolu moo tax loolu moo c'est important pour pour dëkk Afrique yi nañ nañ nañ nañ nañ nëpp na gouvernement yi commencé xalaat nañ diviser Afrique région par région euh. ah, ñu jël par exemple comme euh, Afrique de l'Ouest jël dëkk

plan Modibo Keïta loolu moo nekkoon plan Sékou Touré loolu moo nekkoon plan Valdiodio Mamadou Dia Lamine Gueye loolu moo nekkoon seen plan wante 1962 dañ ne leen waaw da ngeen bëgg a def coup d'état peuple sénégalais bi ne fin xool ñu tëjlu Mamadou Dia Valdiodio Ndiaye ñu tëjlu ko ak ñeneen ak ñeneen Modibo Keïta ñu coup d'état ko rey ko hmm. ah Sékou Touré ñu isolé ko embargo ko Hmm. waaw dugal dugal nag fausse monnaie guinéenne pour écrouler économie guinéenne bi. waaw. te te te kon nag kon ci ñun la. waaw ah, li gën a grave mooy euh, ils sont toujours là hein. il euh, en fait dañu dañu dugal benn système boo xamante ni c'est pour aliéner les gens en fait système yi nga xamante ni euh, ça fait la publicité des publics voilà avec les les PME ou les PSE là moom c'est c'est c'est encore autre chose mais ils ont fait un truc ba nga ah, xamante e. aliéner les gens. Euh, pour qu'ils consomment autre que les produits locaux. quoi. C'est-à-dire que mm. on leur fait consommer carrément, on leur fait croire qu'il n'y a pas meilleur produit que des produits qui viennent de l'Occident. C'est les meilleurs produits. Ben il nii dañ ciy complexé ben complexe boo xamante C'est ben benn uude mun na defar ay dàll yu garaaw yoo xamante ni dàll ça peut te faire 10 ans sur les pieds Bon près du pur cuir dàll yu mm. boo xamante ga Il bi a la il les fabrique là-bas hein. mais Sénégal mm préfère acheter ben chaussure ba nga xamanteni euh, c'est euh, xaw ma moo ko kan moko ko juste pour la pour le nom hein. c'est pas pour la qualité hein juste parce que c'est marqué Gucci dessus hein xam nga lolu bo nekkee ben exemple ngi rek effet culturel ya xaw ma nu mu tudd euh, gel bobo Aya Nakamura yaa ngi dégg mu ngi jóge won mu ngi jóge won France

mais tamit y a ngi jóg à l'aéroport, aéroport ah, nga jóge fu sori nga mais do am envie yenn yi booy ñu koy gis soi-disant star yu bari bu ñu aéroport sax ñu photo len aussi ouais c'est c'est une ah. part que je respecte mais en même temps moi je peux pas promouvoir euh, xam nga quand j'écoute enfin j'écoute pas leur musique mais quand j'écoute Oh Dia là ça me ça me. Oh non mais c'est c'est une nouvelle génération xam nga jamonoy Bob Marley les jeunes qui écoutaient Bob Marley que disait leur père à ce sujet. Eh, ah, il, il, il, de la positif attention Bob Marley. Les attention, mais mon, mon, père, il est né en 1943 de Manglewo. Il est né en 1943. Ah, il avait des paroles. C'est une autre génération. Euh, Earth, Earth, Wind and Fire, Temptation, Yoy la xamoon mu ne bo bon, Bob Marley bi mu amoo gars yi dañuy tux yamba qu'est-ce ñuy est mais <laughs> attends, ouais, mais elle fait tout pour que pour, elle fait pas de la musique locale là, Aya Nakamura là et tout. Elle fait autre chose. Elle fait carrément euh, de la musique de débauche. On est bien d'accord. Voilà. Oui, mais, mais ce n'est pas, pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, Moi, moi, moom moi, bi dafa jóge fu sori Il ngi a mu ngi ah fans a photo moom mu ne fans bi comprendre lu tax mu bañ gars yi gisee ko neneen après grève ko Johnny de ñew Sénégal buggul buggul photo wax ken mu taxaw boy, mu taxaw nu mu taxaw mu taxaw def concert gars yi fess concert ouais je vois ce que tu veux dire waaw foofu la coow li nekk. parce que foofu la coow li nekk. on est on est des fois sans pitié entre africains on est euh, on a tendance à. waaye dañuy jël leneen dañuy jël leneen tekk suñu kanam. loolu foofu la coow li nekk mu ngi ni mu ngi ni sa maam sa maam Njaajaan Njaay ah mooy sama maam ndaxte Jal Diop si kër Njaajaan Njaay la jógee balaa mu doon dem Dakar. dëgg la loolu histoire boobu xam nga ko. waaw wante xool Njajaan Njaay ni ni ni ni niñ ko def ñu ne waaw parce que Njajaan ni sant Njaay bi loolu du du du tur du mhm. sant africain du sant naar mhm. wante nee nañ par force maamam bàyyam moom mooy Aboubacar ibnu Omar mhm. ñu exclure ceddowam bi ñu exclure ka yaa ngi dégg loolu dafa am loolu dafa nekk si ñun lool tamit dañ koo war a dindi ndaxte mënuñu mënuñoo mënuñoo gëstu ci kanam suñu xamulé ku ñu doon. alors ah, là aussi amna na ah. nga am te dafa métti. ok ah. on revient au sujet hein les atomes waaw ñu delluwaat suñu suñu suñu gars yi ñu ngi jégalu eh jaajëf Ibrahima Dia ma ngi lay ziar jaajëf Ibrahima. euh ouais ouais ouais euh, parce qu'on est en train de s'égarer désolé hein, mais c'est <laughs> l'émotion. Euh, on parlait d'hydrogène alors euh, hein? donc on remet euh, rafraîchit la mémoire des gens ngir yàlla ñëw leen. Mhm je t'en prie. ok ñu ñu delluwaat si àll ah, ah, ah la science ah, Cher Anta Diop le gouvernement nous investissons investir science c'est un solo trop waaw. c'est ça qu'on fait ici Nous, ko deful ñu ñu def ko pour ñun ñi dañuy ñu au moins ils peuvent euh, voilà marcher au moins sur les pas de Cheikh Anta Diop ou au moins s'inspirer euh, de de de ça quoi nous en tout cas on est là-dessus. ah man man de man defuma ay étude scientifique defuma jànguma physique yenn yi wa wa sop sop naa ba xam ba xam ci yu bëri voilà ça un peu un peu comme le codage. gars yi doon wax le codage you c'est c'est trop compliqué pour faire des des des machins le codage c'est très compliqué pour euh, le net et tout gamin gamin pour créer des programmes et tout programmeur internet et tout. j'ai regardé le truc deux fois. Après, mon frère, c'est le truc le plus. Même, même un trisomique peut le faire. Tes ah, gars, ils gagnent, des, des, des, 500, 800 euros par heure ou par journée en faisant juste du codage, quoi. Je vous le conseille. Regardez les vidéos sur le codage et tout, machin. Ça peut vous permettre de gagner votre vie facilement sans rien faire. C'est pas compliqué, c'est pas un truc de génie. C'est du codage, c'est simple à faire n'importe qui peut le faire mais de c'est un truc d'intellectuel de de de programmateur de génie d'internet mais c'est carrément faux si tu es un petit peu mm-hmm. mousse tout direct tout direct tout tout tu pourras faire du codage et faire des programmes pour des sites internet voilà des gens et gagner beaucoup d'argent en restant chez toi en ne rien foutant conseil il faut parfois lancer le message quoi le gouvernement il investir dans ces recherches scientifiques et technologiques du do, do, du du wàññi dara day yokk rek day yokk waaw ndax ndax ndaxte technologie am na am na multiple facettes waaw am na am na technologie ba léegi découvrir guñu ko te xam nañ théoriquement ça existe par exemple lu ñu oowee antigravitation la mooy antigravitation dafa nekk euh, am na gravitation am na antigra am na am na gravitation euh, gravitation effet beneen effet bi moom mooy antigravitation xam nañ ne loolu mun na am wante moyen technologique yi amuñu ko wante peut-être Samba Boy bi nek bi nek bi nek bi nekk sa jëppal ya amul amul amul amul euh, yenn yenn situation yi peut-être moom am idée bi bopam biir right wante amul outil yi mm-hmm. te outil yi état bi ak gouvernement ñoko mo mettre en disposition dëgg la amna ci wax mu ne Mohamed Bachir nee il faut qu'on démystifie la matière scientifique pour que elle yi il ko bien sûr mais bien sûr après gars mi ne c'est pas facile non eh c'est pas facile ça dépend peut-être c'est moi qui vois que c'est pas facile mais pour moi c'est limpide hein c'est y a rien de difficile là-dedans donc ouais, le démystifier bay affaire mot yu compliqué yi ñu ciy ba tax na gars yi bu ñu déglee yi rek dañ koy ragal foog na affaire yu grave là alors que c'est c'est accessible à tout le monde il faut que juste nga voilà voilà c'est tout bal ma Johannes mm. non développe s'il te plaît je je te couperai plus ok ah, on revient à l'hydrogène Je vais vous wax réaction réaction de chaîne Une réaction de chaîne bon une euh, explosion atomique Amna fusion atomique nucléaire fusion atomique nucléaire moom un objet qui xam une dafa gravitation gravitation un grand rôle La gravitation dafa am tellement que moom moo ëpp doole sax jamono gravitation si bopam mm-hmm. ah, ñu ngi am am na théorie yi di wax ñu ne bo defee par exemple bo jegee lu ñuy wax trou noir. trou noir mom moy mom moy par exemple bo jëlee euh, euh, nu mu tuddati baignoire. nga fessel fa ndox. Mm-hmm. nga ubbi ndox bi. Mm-hmm. li ndox bi ni muy jaaree di dugg. di jallé ci affaire bi di wëndeelu. di wëndeelu di tugg. waaw ah, lool lañu am ci suñu centre de suñu galaxie bi. Non, la loolu wax voie lactée bi si digg bi amna fofu ben euh, benn trou noir. Mhm. ya ngi dégg trou noir bobu nag nee buñ ko jegee won touti mhm. muñ naka touti euh deux deux unités astronomiques une unité astronomique mom moy cent quarante deux millions kilomètres moom mooy diggante aduna bex jant bi. Mhm. deux fois rek buñ ko jegee won deux fois ñu tok fofu deux secondes. jamono buñ ñu non ñu jege ko rek nañ ko jege rek jamono dina dem vingt ans ba quarante ans suñ fa bàyyiwee quarante ans si jamono day dem tellement que gravitation non la amee doole. Hmm. mais loolu kii expliqué na quoi euh, il est mort maintenant le gars qui était sur la photo là. Steve Hawkins. ouais il avait bien expliqué il avait même euh, je crois été invité par euh, les mecs du Vatican parce qu'il avait découvert xaw <laughs> découvert l'origine de Dieu lui il est fou de ce gars là il a été au Vatican Il a ne au ne sort plus jamais ce truc là parce que faut pas. gravitation les physiciens yo, ko ne lui il avait fait le le le trou noir il a il a dessiné le truc il avait fait un schéma et c'était comme une sorte de cône comme ça tu vois. Mm-hmm. et que. Bon, après, le cône, il n'a pas de trou en bas, en fait. Enfin, il a un trou en bas, il continue, je ne sais pas jusqu'où. Après, Gaël. Peut-être c'est porte dans un autre univers. mais, finalement, lui, euh, après, quand il est sorti du Vatican, lui, il a, il a redessiné un truc où il a, il a fait trou, quoi. Tu vois mm-hmm. Mm-hmm. Et après, il il a fini avec un dessin où le trou, il est bouché carrément, quoi, tu vois où il dit qu'en fait, il n'y a, y a, pas, y a pas autre chose. Je ne sais pas comment, comment l'expliquer. Mais, euh, mais vas-y, vas-y, développe. foofu foofu la coow nek, nekk gis nga gis nga gis nga gis nga fusion fusion nucléaire laa doon expliquer. léegi nag ah. euh, hydrogène. hydrogène moom mooy li nga xam ne moom mooy matière bi nga xam ne moom moo ëpp ci univers bi. léegi nag léegi nag war nañ xam lu tax moom moo ëpp ci univers bi. et puis la mooy sax hydrogène la mooy hydrogène. la mooy hydrogène waaw la mooy hydrogène. Euh, mot c'est difficile hydrogène li xam hydrogène mom moy énergie forme énergie de parce que euh, hydro ak génétique. waaw Allemagne Allemagne. wax ñu euh, élément. élément de l'eau. On ne on sait pas ce que c'est. waaw wa hydrogène la matière yëpp jóge so euh, buñ bu ñu xamee ne trois quarts de l'univers est composé d'hydrogène mm-hmm. peut-être parce que waxoon euh, yaa ngi doon wax sax nga ne euh, nit yi mënuñoo mesurer élément bi gën a tuuti maa ngi lay rappeler benn benn scientiste ku ñu mm-hmm. ooyee Max Planck moom moo bokk si père si si ñi jiitu affaire quantum mécanique mu ne mm-hmm pour mesurer objet bi gëna touti hmm. dégg bu baax de pour mesurer objet bi gëna touti énergie bi ngay pour mesurer que. Hmm. est équivalent à la masse de l'univers. what. yaa ngi dégg. kon. pour mesurer li gëna touti ah énergie bi si investir est équivalent à la masse de l'univers. donc c'est impossible c'est quasi impossible quoi on va dire. ah ce qui veut dire un atome. Mm-hmm. un atome est égal à un um univers. ah ouais merde chaud ah ouais. gis nga gis nga li gëna tout ci si aduna bi. Hmm. Mo gëna sori biddiw bi gëna sori si jawut bi. extraordinaire. so légende. nag am nañ am nañ trois forces. Mm-hmm. moom mooy euh, élément bobu non tax ken xamuñu ko ñu koy owé élément corde lañ koy owé peut-être changer na sax tur. Hmm. Amna la matière X wala matière noire ah ak l'énergie X ou mhm. l'énergie noire so mhm. nee nañ nag bi bi bi bi bi univers bi commencé si axab mhm. atome la commencé atome waaw ah. simple atome so euh, ce qui veut dire euh, loolu moom dama dama ko xalaat ma ne peut-être tamit noonu la demee moom mooy gis nga gis nga atome boobu noonu moom moo nekkoon décidu fin de notre univers. Mhm. yaa ngi dégg univers bobu dafa jeex. Mhm. énergie bobu yépp dajaloo. Mhm. ñëw ci ci espace. mom moy ci dimension bi nii. yaa ngi dégg. moom la la papi néna c'est le particule de Dieu Planck. Hmm. ah mom la papi di wax ni néna mom vas-y continue. lég légui nak si si atome bobu non lépp loy gis. mu ngi fi te si atome boobu noonu peut-être peut-être man leeruma parce que man fekkewuma ko wante comme que hydrogène moo ëpp peut-être particule boobu noonu hydrogène la yaa ngi dégg atome boobu atoom boobu hydrogène la waaye si biir atome boobu noonu amoon na beneen élément bu si nekk mhm. moom mooy l'énergie X ou bien l'énergie noire mm. so matière matière noire la matière X. matière noire la matière X xam galaxie di former. Mhm. Mon tax ba jant former. Mhm. planète di former. selon toi j'ai ma petite idée après je peut-être me tromper hein. selon toi yo, après ce serait pas de la mélanine. mélanine mélanine c'est un peu exagéré xam nga lu tax parce que <laughs> lépp lépp ci hydrogène la jóge carbone sax ci hydrogène la jóge ah ouais ouais ci jëm boppam ci hydrogène la bokk bokk carbone carbone euh, eh, carbone bi gën a dëgër moom mooy diamant hmm. te adduna bi moom mun na defar diamant wante ne boo demee ci planète bu ñu owee Jupiter wala Saturne hmm? diamant mu ngi fay taw right dëgg naa pression bi nek ci atmosphère bob mom mo nek même pression bi nek ci biir biir souf biñu ñu dund. mom hmm. lañ yore seen atmosphère euh muy Jupiter muy Jupiter wala Saturne. d'accord ok. loolu moo tax jant bu tollu aduna mënul nek parce que bu toll won ni aduna bi gravitation bi amul doole bo xam ne na def fusion nucléaire mom moy jël ñaari atome mhm. boole leen. ñaan ñu waxuma chaîne à réaction nucléaire de. Ah, wante fusion nucléaire. loolu mënul nekk so léegi nag am am benn hypothèse ma ne ma ne bu hydrogène bëree ci univers bi. Mhm. peut-être premier atome bi moom mooy li nga xam ne moo tax univers bi am. Mhm. peut-être hydrogène la woon. wante hydrogène boobu dafa ànd ak loo xam ne moo ko muuroon. Mhm. moom mooy la matière X wala matière noire dark matière X la matière noire je crois c'est 25% non 60 non 25% univers matière noire 2% mm-hmm. deux pour matière je crois particulier yi mm-hmm. li mon mon énergie X ou énergie noire d'accord L'énergie énergie non énergie X pour man mon mm-hmm. matière noire entouré atome bi. Mhm. légui nag bi dafa ñëw benn moment énergie bobu non bi nek bi ñëwee matière énergie X. Mhm. mu am doole ak mu toj atome bi. Mhm. yaa ngi dégg lool motax fi mu toll ba légui espé euh, nu la création n'est pas finie. l'espace continue. tout à fait tout à fait. l'espace continue am euh, expansion ginnaaw am na li ñu am ñu ngi wax sax ñu ne ah, dernier dernière découverte yi ñu wax ñu ne l'espace est même plus rapide que la lumière dañu foog ne woon toujours ne lumière moom mooy moom mooy limite moom mooy limite ah, de vitesse. waaw waaw univers bi leer moom mooy limite. Ah, wante l'espace si jëm bopp moo gën a gaaw leer. Oh, d'accord ok. moom mooy moom mooy matière moom mooy énergie boobu noonu énergie pour moy pousser le, d'accord, accord pousser lépp. et mom moy dem di créer di créer di créer di créer di créer di créer. mon mom moom pousser le, lu hydrogène am am solo. parce que sans hydrogène. amul énergie mu énergie sous forme de lumière. Mhm. énergie énergie stellaire mom moy étoile mënul exister. tout à fait sans hydrogène ndox bi ñuy mënul am. te ndox mom moy moom élément final sax. élément final la. moy la base élément élément final la. élément final la nekul élément bo xamné euh univers bi da ko soxla pour exister. d'accord li univers bi soxla pour exister mom moy base ndox. la vie a besoin d'eau. Hein? La vie a besoin d'eau. Donc euh... la vie la la, la vie et la vie a besoin d'eau. Donc, pour créer la vie, nous, on est là, on n'est pas dans l'espace là. Redescends un peu. Donc, <laughs> la vie a attends, d'eau. Attends, il y, a, des espèces, j'ai oublié le nom. Je connais le nom en allemand. Mais ces espèces-là, ils sont microscopiquement petits. Et hmm. ils peuvent survivre à moins 200 degrés. Et à plus 400 degrés. Et ils existent sur Terre ils peuvent, ils peuvent survivre le, euh, ils peuvent survivre le vacuum de l'espace. Lolo amna. Ah genre où on dirait qu'il a plusieurs pattes quoi. Il a une tête de, de, truc. Oui. Il, et une tête, sa tête et une bouche. J'ai oublié le nom là. Le truc qui est au studio là où euh, j'avais une copine là qui voulait qui touchait le truc quoi. Tout le monde était là, personne ne regardait le truc et lui là, je sais pas comment il s'appelle. Aïe aïe aïe aïe. Euh, on j'ai un ami qui a ça dans son aquarium en plus, tu vois. Je pas le Tu vas me revenir, mais vas-y, continue. De toute façon, nous, mm. façon de vivre, nous Jupiter hypothèse hypothèse jazz il dit là. jazz by the way je te salue mon frère.

la ah. moy té lan moy tax bul bi tee moom mooy ndox bi nga xam dafa nek ci biir argile mom moom koy té lol mom lol mom moy def lol mom moy matière noire matière noire bi moom mooy tee galaxie su amul won matière noire le pay dispersé wu ba suñu atome yi dañuy dispersé wu. Mm-hmm. am y a une force y a une force qui tient tout. Mm. loolu ñoom loolu lol moom euh, jaww sax ñu ci discuter dañ ko bi fi mu toll ni dañ ko mënugul japp Mhm. c'est quoi ta théorie face au, par rapport au, néant que je disais tout à l'heure tu me disais tout à l'heure tu disais que le néant n'est pas quantifiable ni qualifiable alors euh, euh, pour, ils n'ont pas d'objet de mesure pour le moment pour le pouvoir le, le, le, quantifier si je peux dire ainsi qu'est-ce que tu en penses toi tu dis quoi là par rapport à ça tu dis que le néant existe vraiment ou euh, il n'y a pas de néant pas de néant le néant n'existe pas. Pourquoi le, néant n'existe pas, Parce que, de, la Terre, de la Terre jusqu'au fin de l'univers, hmm? on est, on est accroché l'un à l'autre hmm. grâce à l'hydrogène. Hmm, Hydrogène, mon faut. D'accord l'autre l'homme imam question ce moi lame moi imam donc bien que si yo yo yangin par exemple man j'ai 40 ah, ans mais est-ce que hmm. j'ai 40 ans j'ai plus de 40 ans l'eau qui est en moi a plus de 400 milliards années tout à fait je suis d'accord je suis d'accord yangin dig légui ne buñ buñ buñ donc mm-hmm. si so ça te fait du bien eh bien dans ces cas-là si je rejoins ta logique au lieu de dire alors euh, prions les ancêtres ou euh, acceptons les ancêtres ou je sais pas ce que les kémites disent ou beaucoup de gens ils disent mais ben, tu peux pas prier les ancêtres parce qu'en fait les ancêtres sont toi tu es tes ancêtres. ils, sont en nous. L'oxygène que tu, les molécules d'oxygène que tu, que tu respires, l'eau que tu bois, tout ce que tu vois, ça faisait partie de. D'accord. C'est un cycle qui continue, qui continue. Et le jour où, où, le soleil, euh, parce que parce que jant euh, exploser et le, t'as, le, truc là, Jazz. Il est Tartigrade, oui, oui. Voilà, il est excellent, Jazz. Merci, Jazz. Il s'appelle Tartigrade, le truc. Euh, jazz, mm. Toujours euh, au point, quoi. Voilà, Tartigrade. C'est vrai. Ouais, vas-y. dans 4 milliards parce que moom yorewul euh, masse bi nga xam ne da koy permettre mu exploser jant bu war a buy buy exploser dafa war yore ngandi masse. Mhm. nga xam ne fusion bu fusionné bu bu hydrogène am jeexee mun na continuer fusionner leneen. parce que gravitation moom mooy tax fusion di am. suñu jant bi nag amul gravitation boobu. dafay mel ni manque. Mhm. da fay melni manque au lieu exploser day gonfler gonfler gonfler après après nag bu el bu dégonfler hmm. point de retour bu un point de retour lañu naine blanche blanche tout à fait je l'ai dit tout à l'heure hmm. wala wala un milliard cara. hmm Allô? Allô, ah, ah, ah ok. ah ok faut faut foofu la ñuy wane importance su hydrogène hydrogène sans mom, d'une dara mais tamit bés boo xam ne amatuñu jant. Uh-huh. ça ne veut pas dire que c'est la fin parce que la fin n'existe pas. Hmm. Tout retourne à, à, à, un point et recommence à zéro. Mmh. Commencement de l'univers gis nga Big Bang théorie Big Bang théorie bi Big Bang théorie bi dañ comme point de départ Big Bang Big Bang bi musul am lu musul am parce que li wax Big Bang dafa nekk loo xam ne dafa jeex commencé à zéro. ok ok ok ok est-ce que est-ce que tu peux faire une corrélation par rapport à l'arrivée de la vie sur Terre par rapport, euh, je veux dire, euh, si tu passes par l'hydrogène, comment tu peux expliquer l'apparition du premier génome humain ou de l'ADN est-ce que tu es d'accord euh, ou tu es en phase avec euh, euh, les évolutionnistes ou euh, toi, tu as une théorie par rapport à ça Moi, j'ai expliqué tout à l'heure, mais euh, je sais pas si j'ai... Je sais pas si j'ai tellement en profondeur. Ah, c'est pas dîner, selon l'essence, en fait. Bah, du ma si dugg en profondeur quand tamit je reste rationnel gis nga gis nga boo jëlee euh, tànku T-Rex ah hmm. squelette tànku T-Rex nga squelette tànku Guinard, waaw benn la. yaa ngi dégg benn la be même anatomie bi la yore. so ñu tekk de côté. gis nga euh, la vie. wala adduna bi. wala univers bi yëpp. dafa mel ni par exemple booy togg dal ngay jël si cin nga dugal si élément ndox nga taal muy baax nga jël ingrédients yëpp dugal nga tëj si cin nga xaar le temps jamono. Mhm. so nga xaar xaar xaar xaar quelque. quelques heures à nga Ce soupe, par pare nga ce soupe. Ah ak a ni ko waxee. ah waaw noonu kese la mën a de. gis nga cus. Ah, ah. gis gis gis nga. man man je me euh, je me je me consacre. je ah. consacre mon temps à comprendre l'univers à travers nos cosmogonies. La cosmogonie peut le dire aussi, par exemple le Créateur. Au commencement, il n'y avait rien. Et était le Créateur. Le Créateur prit un œuf et il metta dans l'œuf tous les éléments de l'univers dans un œuf. le Big Bang théorie le le petit atome le commencé. tout à fait. ça me ça rappelle aussi euh, pendant que quand la femme euh, elle perd les os euh, qu'elle accouche tu t'as la même chose quoi ci biir nen waaw lool nen nen bi nag man pour man nen bi moom mooy atome yaa ngi dégg lépp si atome la commencé lépp peut-être tamit si atome lay dellu ba pare demaat si beneen univers pour recommencer à zéro wante loolu nag dinañ ko fekkee wante xaw ma nag kañ lañ koy fekkee. Hmm. doy na waar de en tout cas. so euh, nga dem nga dem si si si samay cosaan maam ñu wax ko tamit ñu ne borom bi ñent ñeenti kàddu la amoon. Hmm. chronologiquement ndox. safara. Hmm. suuf ak ngelaw noonu la saaxe àdduna mu bàyyi àdduna dem yoonam ok <laughs> Mohamed nee na nee na nee na njaay nga wax wax supp quoi mënoon nga mënoo wal e gis gis gis gis nga gis kaneen yi ah ñoom kan kaneen yi njóobeen ñoom ñoom duñu observé loolu moo tax gis nga boo boo bëree observation da ngay comprendre yenn yi quoi <laughs> wax wax fi chop quoi fa lekk nga dugg ci affaire supp ak yooyu quoi. <laughs> Ah, mais c'est comme ça de énergie tu as besoin de l'énergie de la matière et le temps les euh. trois éléments waaw pour créer l'univers waaw li des ndëkk loolu lañu wax programmation. waaw Wow. sax lépp bay ndëkk programmer si yep si si li gëna tout tuuti si moom mu programmer fa dara bayiko hmm yaa ngi dégg bo jëlee eh, gerte nga bàyyi ko si suuf. Mm-hmm. liñ liñ bind ci gerte bi mom moy tax garab bi jog mu mm-hmm. jog ay gerte. dëgg la. ça c'est de l'observation il faut il passe parfois pour comprendre la vie l'univers ni wala borom bi da ngay observer rek. dëgg la mais te te loolu moom mooy expliquer tamit lutax théorie de l'évolution am ben impact man buma waxé né wóolu naa wóolu uh, um, théorie de l'évolution wóolu naa ko gëmuma ko wante parce que moi observer xale du juddu. Wolou, Wolou, à un certain niveau parce que quand ça arrive. Wolou, Wolou, à gëm du ben. d'accord on est d'accord wóolu j'ai confiance. que que que que la théorie de l'évolution il y a une vérité à l'intérieur. pourquoi ah, merci c'est ce que je voulais dire mais pas. Euh, pas tout, c'est quand même farfelu quand même. Après, euh, quand tu arrives. Oui, c'est un peu farfelu, mais, mais c'est à peu près compréhensible. Parce que si tu regardes, si tu regardes les pattes hmm. euh, d'un d'un Velociraptor ou bien la, patte d'un T-Rex, le squelette d'un T-Rex, tu as un oiseau devant toi. Seulement les pattes. C'est vrai. On va dire qu'il y a des êtres qui ont évolué et d'autres qui, sont, qui ont été. Euh, euh, on va dire, euh, qui, hein, qui sont conçus euh, qui ont été, hein, qui ont été, qui seront jusqu'à la fin, Et d'autres qui vont. La Terre est, est, c'est pas une planète. C'est un être qui vit. tout à fait, je suis d'accord. Doté, d'une intelligence. Tout à fait. Mm-hmm. Comme toutes les autres planètes et le soleil. Tout à fait. Elle respire, elle fait tout. J'ai fait un live là-dessus un jour avec la méditation. Je l'expliquais bien. Moi, je crois en ça. En dehors de ça aussi, je crois que chaque élément a un programme à suivre. Mm. Il est programmé. Mon moi ADN. ADN d'ailleurs, tu es tu es sensible à quelle maladie. Mm. mun la wax si c'est ADN tu na la wax ñaati at tout à fait. ñaati ñaati at ngay dund ñaata at ngay dund loolu yëpp ADN da koy wax kon man nag évolution d'une part gëm naa ko lu tax parce que gëm naa ne liir du juddu dox. Hmm. wante liir dina juddu muy ndànk-ndànk muy ram toog tenk tànkam benn tànk devant l'autre ba dox. non mais moi moi je parlais de mutation hein. je parlais pas de d'évolution dans ce sens-là on parle de mutation. Quand tu écoutes les darwinistes, on te, Pour moi, ce n'est pas, une mutation. non, mais non, mais quand j'entends les darwinistes, ils parlent de mutation carrément. Quand tu les écoutes bien, leur truc là, ça dépasse euh, ce que tu dis là. Qu'un enfant puisse ramper après marcher, euh, euh, ça, on va dire c'est dans l'ordre des choses. quoi. C'est toujours son être qui, est, qui évolue, on va dire ça. Mais après, quand tu écoutes leur truc, c'est vraiment euh, est-ce que l'homme ne peut pas ou euh, les animaux ne vont pas muter quoi pour devenir autre chose. Ah, il faut s'adapter. Il, faut s'adapter. Regarde par exemple, si tu es enfermé dans une chambre sans lumière, hein, pendant deux ans, trois ans, tu sors, tu ne seras pas noir. Ah non, ça c'est clair. Ni, blanc aussi. Ah, c'est clair. Parce, parce, que euh, l'organisme humain, c'est une machine. elle s'adapte vite. Donc, et ça, ça, ne concerne pas seulement les êtres humains, ça concerne, euh, ça concerne tous les, tous les espèces. Un exemple, un, gars a fait une expérience. Il a, il, a, il a pris deux cafards. Un, cafard, il vit dans, dans une atmosphère comme la nôtre. Dans l'autre, dans, dans, dans un autre box, dans une autre boîte, il y a un cafard où il y a deux fois 2% euh, plus d'oxygène. Mm. Il a fait l'expérience. Même pas une génération même pas une génération. Euh, le cafard qui vivait dans, dans, dans, dans l'atmosphère normale avait la taille normale. Par mm. contre, le cafard qui vivait dans l'atmosphère avec 2% plus d'oxygène, il a grandi, il a fait une croissance deux fois plus grande. D'accord. OK. Mon op benen bi OK. Mon op dañ ko bind ci deretam. Légui nak solution nous en tant qu'être vivant on a le contrôle mais on n'a pas le contrôle. on n'a rien je sais très bien. sur le plan le plan cellulaire c'est d'autres qui ont le contrôle. il y a plus de 1 hmm. milliard d'espèces qui vivent sur notre peau. exactement un centimètre carré de notre peau il y a plus de 1 milliard milliard de façons de bactéries qui vivent dessus. on les tue tous les jours en se lavant puis après de nouveaux reviennent et tout etc voilà. Mhm ce qui ce qui veut li que bëgg wax mom moy adaptation dafa am. lool ah ken ko c'est même la définition de l'intelligence hein donc euh, c'est la faculté d'adaptation. Euh, mom c'est clair c'est c'est juste que je comprends pas en fait euh, théorie de l'évolution après buñu démé ba sori on va voir qu'il y a fini le wax au le chaînon manquant à un moment donné c'est là où euh, c'est un peu bizarre. Là, ça part en, sucette, quoi. Là, euh, tout s'écroule, quoi. Donc, oui, mais ça ne s'écroule pas. Ce sont des théories. Ah, des théories. Tu, sais, là, là, où les gens se trompent, ils croient que oui, la science, il dit tout la vérité. Non, c'est pas ah. ça la science. La science, c'est avoir une théorie, théorie, pouvoir expliquer cette théorie, mm. et peut-être un jour, un autre viendra, il va mettre cette théorie aussi à, mm. l'épreuve. Mm. Et si elle est fausse, elle est éradiquée et on mettra un nouveau dessus. C'est ça. C'est ça la science. Mais pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est forgé. Ça fait même pas 10 000 ans, on, fait des expériences. Ça fait même pas 100 ans, on a découvert Lucie en Éthiopie. Hein? Et on croyait que oui, l'être humain vient de, euh, du côté de la Mésopotamie Pipapo. Et même pas deux ans de cela, ils ont découvert euh, un, corps d'un homo sapiens, c'est notre espèce, datant de 300 000 années au Maroc. Mmh. D'accord. D'accord. tape, tu verras. Non, non, non, je vais regarder, je vais regarder ça, mais en même temps, moi je suis. 300 000 années au Maroc sur la provenance de, de, de l'humanité toute entière sur, euh, par rapport aux singes, quoi, ou par rapport à nos idées comme. Lucie, je crois pas trop. Moi, pour moi, ça tient pas. Pour moi, euh, non. Parce que, enfin, si tu regardes le truc. Euh, non, ça, ça, ça, tient, ça tient pas encore moins, encore moins que, que l'être humain fait 6000 ans sur Terre. Moi, pour moi, on est, on est là depuis plus, plus longtemps. Enfin, on n'a même pas de date par rapport à notre. notre... Les, les, les, Sumériens parlent de Anoukani, et comment ils ont créé l'être humain. <laughs> Oui, mais, les Sumériens, ça fait même pas 10 000 ans. Ouais, mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, civilisation nous, nous, nous, nous, Sahara bi nous, nañ ça fait plus de vingt mille ans tout à fait civilisation nous avons momification mille ans avant l'Égypte pour pour d'après ce que je sais, Nit Kounoul, Ken Datewuko, jusqu'à présent, personne ne sait depuis combien de temps il est là. Nit Kounoul, là, hein. je parle bien de, de l'homme mélaniné, africanus ou comme tu veux. Ken Khamoul, Kalilofi Nek, depuis combien de temps, Akfumu Djugé. Voilà, moi, c'est ce que c'est ma conclusion. Si tu as non, une... xam xam naa xam naa ko wante tamit euh, nañ nañ nañ nañ nañ nekk sujet bi daal sujet bi moom est-ce que science mën nañ ko wóolu science bien sûr mën nañ ko wóolu ndaxte ndaxte sans recherche yaa Peter sans sans recherche sans recherche scientifique. mënuñu hmm. toog par exemple fii nii di waxtaan. dëgg la sans recherche scientifique. sans recherche scientifique euh, hmm. euh, sans recherche scientifique amul médicament. amul vaccination sans recherche scientifique dañuy gën a duñu xam dara luy xew sur aux. vous savez même pas. ça fait même pas deux cents ans dañ foog ne woon adduna bi ni mu mel nii noonu la mel noonu ba benn météorologue bu nekkoon fii Allemagne mu mu ne waaw pour man de man àdduna bi ay ay ay la yaa ngi dégg ay plateau la dañ nekkoon benn après nag ak tremblement de terre ñu dispersé wu ñëpp reetaan ko waan léegi xam nañ ne li mu wax dëgg la ndaxte boo xoolee Si, islan, eh, islan, fòf moun mwen digi osnya Atlanti. Ammoun gandam prebou van ek, prebou moun mwen kontinev dem pou pole sud, mhm. pole nord pou pole sud. Mhm. Afrik moun mwen ben nan kotevi, Amerik moun mwen ben nan kotevi. Mhm. Chak ane moun mwen bouje de 2 mm, chak ane, de 2 mm, moun mwen yok, moun mwen yok. Le mamel moun mwen ne ekzampi mwen lolo amnen. So... sans sans science kon du ñu xam loolu sans science du ñu xam du ñu xam univers bi parce que tamit ça fait même pas six mille ans ñu ngi gëmoon ne adduna bi dafa tàcc ni pizza. <laughs> waaw loolu lañ gëmoon de. ay saa nag de loolu gëmal <laughs> gàm loolu la ñu gëm loolu la ñu gëmoon. Ah. wóor na yàlla loolu la ñu gëmoon. te am na ñu ko gëm ba léegi. gënal gàm boobu léegi. <laughs> gënuma gàm boobu ndaxte day réeral nit te réeral baaxul. waaw dañoo war a leeral les gars yi. dem na gaan yow doo ñu bàyyi nag yow ku nekk ak sa sa sa. waaye adduna yu tàcc. adduna yoo xamante ni bii c'est fort comme pas ton globe ton truc globuleux là. Il y en a qui croit fort que c'est plat, c'est tout. Vas-y, chacun son mot waaw bu àdduna bi tàccee bu àdduna bi tàccee kon lu tax nu ñu mën a expliquer euh, éclipse solaire ak lumière. <laughs> Ah. waaw man doo ma sonal de man xaw ma man man mooy loolu quoi man xaw ma man j'en sais rien xam nga parce que man yooyu j'ai pas la science infuse mais y a des trucs qui sont quand même bizarres nag soi yi munoo après y a des trucs qui sont pas expliqués certes tu vas me donner une réponse tu vas me dire. Non, mais je suis d'accord qu'il y a des trucs qui ne sont pas expliqués, mais ça ne veut pas dire que la Terre est plate. Ça, ce sera ton mot. Mais... La Terre, elle n'est pas plate, elle n'est pas ronde, elle est sphérique. Bon, ok. Parce que, à mon vidéo, vous le yonde, gars, <laughs> de seen expérience c'est 20 000 euros. Ah, euros seen 20 000 euros nous dépensé ko léegi Les gars, benn def benn pas à la même hauteur que beneen plate bi après nag ñëw saa waay demal treize kilomètres léegi nag bu lumière bi jaaree tout droit kon mooy loolu bu dem lumière amee bi jaar mu ne dem <laughs> xam nga boobu la war a ree ba sonn quoi mais suwaay Euh, les textes là, après qu'on parle des textes bibliques et coraniques, ils nous disent des choses. Et hein, si tu as la foi et si tu es un mec, euh, tu peux pas casser la foi des gens comme ça en leur disant. Non, moi je casse pas. Ah! mais pas parce que les textes disent des choses, boy. Hein, euh, ça euh. porte à confusion. C'est pour ça que je dis laisse ce sujet là. C'est sensible, tu vois. C'est Non, mais je te dis que ça fait 6000 ans, jusqu'à 6000 ans, les gens croyaient que la terre était plate. Mais en effet, la Terre, elle, n'est pas plate. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, preuves que la Terre n'est pas plate. Et il y a beaucoup de preuves, selon certains platistes, qui prouvent que la Terre euh, est plate. et pourtant, ils n'ont même pas, ils n'ont jamais fait une expédition au pôle Nord ou bien au pôle Sud. Et les euh, mecs, après, ils, parlent, ils te parlent de, des fusées qui tapent sur le dôme et tout, tu vois, de firmament. Euh, attends, attends, attends, il y a un truc là qui est très bizarre, sincèrement. Après, oh, tu seras jamais d'accord, si je te connais, hein, tu vois. Mais euh, quand les mecs, les astronautes là, quand ils prennent les fusées, la NASA là, quand ils balancent ces fusées là, en général, et souvent, je te le dis honnêtement, on dirait, franchement, il y a, y a certains fusées, même, on dirait qu'ils passent, qu'ils font... Euh, une courbe comme ça, ils retombent encore sur terre. C'est-à-dire qu'ils vont pas. Je l'ai vu, j'ai vu des vidéos comme ça. Et des fois même, attends, attends, je l'ai vu. Hein, je te parle pas de choses. Euh, j'ai vu des fusées lancées et qui ne vont pas jusqu'au, euh, tu vois, dépasser stratosphère, etc. Le truc, il, se courbe et puis il retombe dans l'atmosphère normale. Deuxième truc, j'ai vu carrément des astronautes, on aurait dit qu'ils sont dans de l'eau on aurait dit qu'ils sont quelque part où il y a de l'eau, que les mecs, ils ne sont pas dans l'espace. Ou alors, l'espace, est-ce que l'espace, c'est de l'eau euh, Je ne sais pas, tu vois, où il y a de l'eau quelque part. Explique-moi ce truc-là, moi, je... L'espace, l'espace, c'est un manque. Euh, il n'y a pas, y a pas d'oxygène. C'est pourquoi, c'est pourquoi ça, ça a l'impression. Y y c'est un vide, vacuum. Je ne sais pas comment on dit le mot en français c'est un vacuum. Il n'y a, pas de pression. <laughs> c'est pourquoi ça. Euh, les, a les, les, fusées qui, les fusées qui font le, le, le, euh, la courbure là. Bien sûr, une fusée fait une courbure quand elle part dans l'air. Pourquoi hein? Pourquoi il fait une courbure ah, Aérodynamique. Il ne part pas tout droit. Une fusée ne part pas tout droit. Il fait une courbure. Et pour aller où la planète fait sa rotation, oui. Tu comprends? Ok, d'accord. La gravitation, quand, quand, quand, il fait sa rotation, la fusée fait. Il suit. Euh, comment, comment je peux expliquer? Tu prends, tu prends euh, comment s'appelle? Euh, un, un, bouton, tu le mets sur une file et tu tournes. Tu comprends? <laughs> ouais. Ta main, ta main, c'est la Terre. Le bouton, ça, c'est le fusée. <laughs> C'est comme ça, par exemple, fonctionne une orbite. Ah, je comprends, ouais. Oui. Pour lancer une fusée, c'est le même principe qu'ils utilisent. Il Ils, plongent, dans l'atmosphère comme, comme un poisson. <laughs> c'est pourquoi il peut partir dans l'espace. Il ne peut pas partir tout droit. Ah, mais c'est... Ok, d'accord. Moi, je prends en compte ta, ta, théorie. Je vais aller voir ça. Moi, je vais vérifier ça. Mais en tout cas, c'est très bizarre. Et puis, on, on, entend de l'eau carrément, on entend les astronautes. Mais là où tu es, il y a, y a un centre. C'est très bizarre, je te dis. Et toi, je savais que tu allais. Tu vois Vous n'avez pas un, observatorium là où vous êtes À Toulouse Oui. Je pense bien. Non. Cherche, cherche. Ah, si, si, si, on si, si, la cité de l'espace. Qu'est-ce que je raconte Si, si, si, on en a. On en ou, tu peux prendre un télescope. Ouais. Oui. Après, demande à un de ces gars-là, est-ce qu'ils connaissent euh, la, transit de ISS? Après, tu prends un jour, tu t'assois, tu mets ton télescope et tu suis la transit de, euh, du vaisseau ISS qui transite la Terre. OK. Après, pour une autre preuve, tu attends euh, l'éclipse lunaire. Quand l'éclipse lunaire vient, tu observes la Lune. Tu restes au calme, tu observes la lune. Tu verras. Je vais faire un live exprès là-dessus, la tête de moi. Je vais aller prendre. Je vais aller voir les, les mecs de la cité de l'espace de Toulouse. De Toulouse là. Je vais aller, euh, je fais un live direct avec eux, avec <laughs> l'horoscope et tout, et tout. Ah, l'horoscope, le télescope et tout. Euh. Le télescope. Et puis tu verras, tu verras durant l'éclipse lunaire que tu verras la forme de la Terre. Parce que l'éclipse lunaire, c'est le soleil la Terre et la Lune. La Terre se trouve entre Soleil et Lune. Après, tu verras la forme de la Terre qui, vient en face de la Lune. Tu verras qu'elle est ronde. la ah. théorie, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te, bloquer parce que chacun a sa façon de voir les choses. Et eh, Gelawar, Gelawar Mbaye, Gelawar, j'avais vu sur une discussion de Diouf euh, l'atlegor il demandait est-ce que, est -ce que l'origine de l'ADN et tout machin, euh, je ne sais pas hein. si le live qu'on a fait aujourd'hui, ça t'a aidé un petit peu à comprendre euh, Gelois, ce que je peux expliquer à Gelowa, la molécule du carbone, la molécule du carbone est la seule molécule que l'on connaît qui peut s'accrocher avec d'autres molécules. L'hydrocarbone, moi je lui dirais. Oui, l'hydrocarbone. C'est la seule molécule, c'est la seule molécule qui peut être avec d'autres. Hmm. C'est grâce à elle qu'il y a la vie. merci beaucoup de nous de nous prêter ton mari là un petit peu. il faut que les gens cherchent sur l'hydrocarbure, euh, sur la molécule du carbone. C'est la, seule molécule qui peut être accompagnée d'une autre molécule. Il est compatible avec toutes les autres molécules. C'est le seul. Les restes ne peuvent pas. Mm-hmm. Tu as compris? Les minéraux restent avec les minéraux. Euh, certaines matières restent avec d'autres matières, mais, mais euh, l'hydrocarbone, la, euh, molécule du carbone, il peut être avec un minéral, il peut être avec un cristal, mm-hmm. il peut être avec, avec une autre matière. C'est pourquoi on vit. Mm-hmm. Dans l'être humain, il y a tous les éléments. Tous les éléments, de l'hydrogène jusqu'à l'or, est, est dans l'être humain. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mm. Et ça grâce à l'hydrocarbone tout à l'heure, j'expliquais, Manon expliquait, vous voyez, quand, euh, quand on respire un petit peu, c'est une manière euh, de, de, faire vivre justement la flamme ou le carbone qui est à l'intérieur. Hein. Euh, c'est comme quand tu as ton feu, là, quand tu as ton, ton, ton, ton, fourneau, tu mets des charbons dedans, tu allumes le feu, il faut de l'oxygène pour pouvoir le, faire vivre la flamme qui est à l'intérieur. quoi. Nous aussi, c'est pour ça qu'on mhm. respire, tu vois pour faire vivre ce truc qui est à l'intérieur, qui brûle, hein, qu'on appelle la flamme ou la vie ou ce que tu veux. On a besoin d'oxygène, de, respirer pour que le carbone qui est à l'intérieur puisse se combuster et puis, euh, puisse fonctionner, qu'on puisse vivre. quoi. C'est le même procédé. C'est le même procédé, ce que je disais tout à l'heure. Mais écoute, boy, euh, hmm. tu vois. Je te libérer. dernier mot. Vas-y, tu, closes le truc ou pas? Ah, nous, nous, nous,

la moy radiation la moy radiation radiation mom dafa andax vitesse. ouais, bon defé ni sa loxo Tango bi ci radiation. ça. fait radiation ñu ne malaika mo gëna gaw lèr imagine vous ne sa kanam radiation bi muy joxé day nit bi automatiquement. Mm-hmm. amul sax wax lo xam ne moo gën a gaaw leer. radiation bi muy andal parce que vitesse bi muy andal bu mhm. taxawé day éne day day day nuute day propulser radiation. Mhm. lu taxaw si wetam day dee. Mhm. ok. loolu loolu loolu gëm ko ko wala gëmoo ko. Bah, ba c'est une probabilité jant baa ngi jant baa jox radiation de. wa wa Tangor bi radiation la. Oh, c'est clair. Ces radiations bougent, bougent à, à, à, la vitesse de la lumière. day def 8, 8, 8 minutes lay def pour radiation bi jot ñu. dëgg la c'est vrai. yaa ngi dégg kon de kon loo xam ne mu ngi toll ni ab malayka. Mhm. mu ngi moo gën a gaaw leer. waaw kon radiation bi mu toll. bu uh-huh. taxawee sa wet. cancer ngay am zofot tout de suite. et de léegi c'est vrai j'avoue. c'est ça si. waaw loolu amul wax. so loolu moo tax gis nga bind yi. Oh. lu bëri dañ koo def parce que tamit dañoo jël si yenn lépp pour boole ko si pour mun a mun a àndax xam-xamu jamonoom pour mun a jotli yenn xam-xam yi exemple baa ngi nii waxoon naa la ko ma nekk tooraa bi ñu ngi ko bind bi peuple Israël génnee. Égypte. sa Babylone. waaw bi ñu génnee Babylone lañ commencé bind tooraa. Babylone, je dis Égypte, ouais. waaw foofu foofu lañ commencé bind Toora. Hmm. te histoire prophète Noé ah histoire kif kif sauf que Atrasis mom dafa yónnee ñetti pitch. ñaari picc yi dem delu, troisième pitch bi eh, si bible bi ñu ngi né ab ah, pigeon bu weex si si si si si mythologie sumérienne bi ñu né corbeau noir mu gis ne corbeau bi delluwul mu xam ne taw bi arrêté na mu dem koste yaa ngi dégg wante saa waay tabax na tamit ahab nu mu tawee ni ñu koy awee sax. bateau ships wala. kii bi nu mu tawee bi. arche bi moom tam dafa tabax arche ndaxte dañ ko ko santaane mu tabax arche. mais xoolal si famille am. mais nag gis nga li liy wuute nag si affaire yooyu yëpp le seul truc moi je je ce que tu dis Euh, pour pas aussi euh, aussi mes auditeurs là qui, qui me suivent et qui sont croyants hein, parce que ñom li nga xamante ni moom leen mo leen téye moom moy li nek sen xol moy la la foi kooku moom ça dépasse même mon entendement man je ne comprends même pas cette dimension là parce que c'est ne ceddo yi ceddo yi xoolal balaa balaa balaa balaa naar bi wala tuba bi do ñëw di wax mbirum benn yalla ceddo yi xamoon nañ ko D'accord, mais les gens qui, ont, qui croient à ces livres-là et qui croient, qui, qui, qui, croient à, leurs prophètes et tout, ils ont quelque chose, ils ont la foi. Et c'est ce que je te dis, c'est ça là que, moi, qui me dépasse même des fois parce que avec la foi, ils peuvent arriver des fois à faire des miracles ou tu vois, parce que c'est ce qui les fait vivre en fait.

déglu yonente bi si hadis la. ah yonente bi mu nekk ah. waaw léegi boo leen gisulee foof foo leen di xool mu ne ah ñu xool xanaa si sunna bi mu ne ah boo leen ko gisulee foofu foo leen di xooli ñu ne ah si farata mu ne ah boo leen ko gisulee foofu yonente bi moo koy laajte ba léegi boo leen ko gisulee foofu foo leen di xool. ah yi xool gisuñu alternative ñu ne ah kon dañoo war xalaat. Ah. jéem a xool réponse d'accord xadis boobu bu nga ma jox numéro bi mun nga ma jox euh, authenticité bi affaire yooyu laajteel euh, monsieur Kan, monsieur Kan, mon. Euh, Mohamed borom sikkim la xam ko Mohamed El Bassir, génneel ma hadis bi Kanaan génneel ma hadis bi Fadiallo génneel ma hadis bi bu fi donc je vous attends tous pour ngeen génneel Je vous bi Johannes boobu non, hein, ah s'il vous plaît voilà yonente bi il n'a rien laissé figé <laughs> loolu moo loolu moo tax Cheikh Anta Mbacke Cheikh Anta Mbacke mom moy tourando Cheikh Anta Diop. waaw mom dafa gëmoon affaire mécanique ak science. Uh-huh. ndaxte rien n'est figé dans une pierre. d'accord d'accord yenn saa yi fi ngay yenn saa yi yenn saa yi ngay gis butéel nga changer perspective doo gis butéel. Hmm. waaw. dëgg la. tout dépend de de, comment ça s'appelle, de comment tu vois la chose, comment tu perçois la chose. Salut eh. eh Eh Ça va, bébé <laughs> Yannick, pourquoi tu pleures Comment on dit ça en allemand Qui moi ça, mam Mam Simon. Mam Simon Oh Yo, Eric. ok ndeysaan moo tax ma ne foog ma libéré foog ma libéré papa ji. Mm. ndeysaan mu ngi xool moom tam daa am ay rasta moom tam daa leetu. ah d'accord il est beau tout beau comme ça là. wala bébé. <laughs> dinaa la ko andil dinaa la ko andil mu seet si la. non man il faut que ma ñëw. il faut que nous nous nous nous nous nous nous quoi. non faut nga nous Toulouse yow. France. gilet France. <laughs> eh y a pas de jaune à Toulouse ça va on est calme ici ça va tranquille. <laughs> je vous invite à en France là quand vous venez venez à Toulouse directement. incha allah. Euh, benn problème. incha ok incha allah. <laughs> ma bàyyi la. xam naa xam naa nañ gisante si benn poste bu ñu wax affaire terre oh, yaa ngi gën a xam ba ah. <laughs> allez vas-y ciao. <laughs> jàmm waay jàmm ak Et eh, attends, Kanan, t'avais une question ou pas Attends, attends, avant de partir, Kanan il me dit qu'il avait une question. Kanan, non, non, wax t'avais une question pour me poser que Johannes xaw vraiment, vite fait avant qu'il parte. Kanan, vite fait. T'avais une question, tu m'as dit Kanan ça. Il m'a dit, vas-y, bala Johannes il là, il ma question Si tu peux l'écrire vite fait, voilà. Euh, allez, je vais le laisser partir hein, sinon. Kanan. Je te laisse encore 10 secondes. Par rapport au... Ah, par rapport au mami, moi, Ilan Par rapport au mami, waouh. Mais tu l'as? Précise un peu. Tu waaj nous, il faut nous yi ñu ngi ndox bi ngay lekk lekk la papi allez vas-y pose ta question avant qu'il parte posez écrivez la question je lui pose avant qu'il parte par rapport à la procréation nena, mami avec la procréation nena, la procréation la procréation la procréation euh, ce que la cosmogonie dit au commencement il y avait que Dieu il y avait que Dieu et Dieu euh, euh, Dieu dans beaucoup dans beaucoup de cosmogonies africaines Dieu mm. ne parle pas beaucoup mm. Dieu ne parle même pas. Mhm. Il fait son acte et il laisse. C'est ça dans la cosmogonie. la, création, ils ont mis Dieu et Dieu a créé et c'est fini. Et c'était fini. Son boulot était fini là-bas. D'accord, ça c'est clair. Après, il creusera. Après, j'ai une autre question vite fait. Euh, papy Mercurial, Mercurial qui dit gravité quantique

ak ah, samay xam-xam ak ah, ah, internet ma utiliser que comparer samay xam-xam. yaakaar ne bu ma bu ma neexee ma jàpp ko bu ma neexulee nag du ma ko jàpp. ok wante wante wante wante wante science quantique mom lu neex la. science quantique lu neex la ndaxte gis gis nga gis nga euh, dimension bi nga xamne mom moy fi nga xam li gëna a tuuti foofu la nekk. dund fa ñaari seconde mom moy 4 milliards suñu jamono ñaari seconde moy 4 milliards suñu jamono kon de kon lolou neex na torop waaw peut-être tamit euh, duñu dem ay ay ay yenen jawut dañuy delluwaat rek si biir ok fi nous xoot fofu lañu la ñuy dellu pour pële si beneen univers on ne sait jamais personne n'a survécu revenu pour dire ce qu'il y a c'est clair ah. <laughs> et celui qui vient qui part il revient il dit ah <laughs> on va faire après nos théories là-dessus. Ok, ok. Yo, yo, on va se rattraper plus tard. On va <laughs> easy. J'ai te ouais. easy jàmm t'inquiète. xewal. waay il est fort hein. il est fort hein. il a il a été bien là hein. il a bien expliqué des des, des choses hein. bon heureusement qu'il m'a pas contredit et qu'il a été dans mes bottes. Donc je disais la même chose, même si euh, c'est parfait. Alors qui je vais faire entrer Gelowar Mbaye, il était là avant Marginal. Gelowar, j'espère qu'on a répondu à ta question sur la création ou sur l'arrivée ou l'apparition de l'ADN sur la Terre. Donc Gelowar, nous les neex top trop top magi trop sur ngi suivre <laughs> suivre affaire bi mais ça m'a vraiment plu jeunesse aussi tamit. fi mom xam-xam lañuy ñuy wax li ñuy yëkkati ouais yi ci niveau quoi <laughs> loolu rek. waaw non wali man man euh, vraiment depuis un moment maa ngi suivre ak jeunesse sur Facebook et tout réseaux sociaux yi euh, d'ailleurs on a ben discussion buñ amone sax maa ngi lay wax nan la vraiment c'est on a été dupé au fait le Oh, Dauna. Oh là là là là, dommage. Il va revenir. Il va revenir, il va revenir. Gelwa, Dougatal me dilat là. Na connexion là, voilà, une erreur. T'as dû toucher un bouton, voilà, un truc comme ça. Saïd, mon Eh, hey, Saïd, Saïd est là. ça c'est Al Saïd. Chinese Touré. Je me dis, ah, Lolo il y a 18 000 monde, il paraît. Chini, boy. boy dugal ma jël lo si nga wax ak sama gaay fi ñu xam lu xam da day la làqu rek bàyyi sa la làqu bi xam-xam bi nga yoré sa dëkk partagé ko ak nit ñi leen yalla jappé wa na dugat dugaat wa wa il est revenu tiens je vais le refaire entrer après je vais faire entrer marginal allo dafa tàgg ngi jégalu waaw dafa daggoon wa waaw ah, waaw donc on a été orienté sur euh, la schéma orienté pour euh, endormir le noir si tu veux dans la science on est néant en fait le peuple noir est peut-être voilà mais les choses qui sont passées avant l'histoire parce que quand on parle de religion c'est un truc personnel comme disait Cheikh comme disait jean mais les pratiques religieuses les pratiques religieuses quand on revient sur ça mm-hmm. le tronc commun comme notre pratique ancestrale moi par exemple Khambo boo xoolee xamb xamb xamb rek rien que xamb rek ça parle xamb. oh. dagg waay. je sais pas pourquoi ça coupe comme ça. c'est sa connexion à lui wala c'est moi. Faut mu ñëwaat na ñëwaat li nga wax c'est intéressant gi wax. faut que tu reviennes reviens gi comme ça ma ne je sais pas hein, tu vois peut-être que reviens-nous Geloa. Johannes, tu te déconnectes et tu reviens. Peut-être c'est ça, ça vient de toi, mais je crois qu'on nous entend. Les gars, si vous m'entendez là, faites-moi des pouces. Est-ce qu'il y a du son S'il y a du son là, s'il y a du son, faites-moi des pouces ou un truc comme ça. Bon, voilà. Il y a du son. Il y a du son, il y a du son, il y a du son. Quand ici, là. Mais Gelawar, vas-y, rentre et reviens là encore. Souvent, moi, a un petit problème. C'est dommage. Gagner une nuit des gars, hein. donc euh, ça va bien Armou dougal con. kon Dougal, ma nena na mi ngi fi dugalaat ko gaale la ñu ngi donc le son est bon Johannes ça vient de toi à mon avis. allo. Ouais, day dagg xam naa fi nga nekk la wala je sais pas hein, peut-être. day dagg non damay dama nekkoon doon dox sànq dama tooy woon ci guddi. ok donc yaa ngi woon ci xamb yi ngay expliquer. voilà donc euh, boo xoolee xamb rek. xamb c'est déjà quelque chose c'est déjà quelque chose boo xamante ni. Mhm. rituel xamb bon, xoolee bon affaire religion dafa délicate mhm. mais xool xam xeer mo fa nekk xeeru météorie mhm. moy les deux outils de la science que nos nos aïeux ont touché dès le début de l'humanité dëgg la météorie mhm. pour le bois le fer ak la roche d'accord oh c'est Zuckerberg, hein. Zuckerberg, là, comment Zuckerberg, Zuckerberg. Hein? Zuckerberg, ça signifie montagne de sucre. Zuckerberg, Berg en allemand, c'est la montagne. C'est une montagne. Zucre, c'est le sucre. Montagne de sucre, Mark Zuckerberg. C'est ça son nom. Montagne de sucre. C'est chelou ça. Hein. Un gars qui s'appelle Montagne de sucre, quoi. Mark Zuckerberg, le gars du Facebook là, son nom s'appelle Zuckerberg. Zucker, ça veut dire sucre.

donc on en a bah. parlé développer nañ affaire bi développé nañ pendant un bon moment pendant presque deux ou trois ans ci benn ci benn page Facebook mais nga xool le rituel bi ñu koy defee. Mhm. ci xamb. Mhm. boo demee mag kaaba googu xeer la xeer météorite bu ñuul. oui ya tout à fait ouais tout à fait. Mhm. xeer boobu moom ngay fekk aussi ci xam bi te xamb tour la ñuy wax foofu aussi dañuy wër tour la ñuy def. donc le pratique est le même. Moi, ne faut pas tu rejeter ce que nous. aïe aïe oh naa ko dugalaat de wallaay du ma la reviens mon frère reviens nous vite Fille, mon mon on a des gens assez ouverts tous les gens qui sont présents ici ils ont l'esprit assez ouvert pour comprendre toutes ces choses là. Et ceux qui sont croyants continuent à être croyants, à accepter. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois Et nous, on, fait. Euh, on fait, on fait, on a la subtilité de pas offenser les gens qui croient aussi, tu vois. Donc, euh, donc ici, on ne fait qu'échanger du ram kham tu vois. Donc, euh, il tu voilà donc faut pas le laisser non Kalan, je le laisse pas il faut qu'il parle mais il a problème de connexion, ko ziar euh, Ndoy Sami ñu ngi lay ziar foo ko gelawaar dugg si de gelawaar xam naa am problème gelawaar mbay gelawaar mbay daw na de Oh, dommage. peut-être il va régler ça, il va régler ça, ça, son problème de connexion, après il revient. même un des hommes de Mam Cheikh Ibrahim l'a dit, il l'a dit, c'est que Kham Aktour, si Hey, le Hey, il faut qu'il revienne, hein ah non Guelwaar mon daw si il faut que tu reviennes mon gars Il faut que Geloire revienne donc aujourd'hui hein, le live c'était sur euh, l'hydrogène l'eau l'origine de l'eau l'eau, donc l'eau, ñuy l'eau, hydrogène l'eau, l'eau, ndox am bu l'eau, euh, côté amul blème xam-xam bala mo neex confrontation d'idées yi am. ouais tu m'étonnes yow mom ngatché nga laa yow mom boko ci soi Mohamed El Bachir tout depuis le début mon frère tu m'as montré euh, vraiment ton ouverture d'esprit te teewul euh, wax deug yalla euh, voilà quoi tu vois li nga gëm nga gëm ko ba légui te defo lu dul di jang di yokalé aussi tu vois le moom ngàcce nga franchement. voilà gars yi war nañu roñ ci yow yow ak kanaan ak fa ak yenen ñi ñi may bañ a sini code ardo euh, ñoom ñom ñom ñom ñom gars fi nek tu vois Mor job ak ñom seen ak ñoom ah ah code Codou Ardo sama jigen ah hein, tous ces femmes là qui sont là et qui qui sont ouvertes d'esprit ah di julek di japp xam nga mais téwul ils sont elles sont ils sont assez ouverts pour euh, aussi apprendre d'autres choses xam rek la parce que xam-xam lepp ci yalla la jëm te gars yi fi nek ñom Johannes ak ñom ku mel ni Gelowaar ak man mi ak ñeneen ak ñeneen ak jazz ak ñom ñeneen ak ñeneen je pense pas qu'on a un esprit ba xamanteni on veut amener les gens euh, euh, dans dans dans de mauvais sentiers quoi lolu taxu taxuñoo jóg ñun yóbbu leen ngeen bon wala bon lo nit tax ñu taxuñ taxuma jóg man daa en tout cas lolu taxuma jóg sama xol mom lu bon nekku ci bay yéene nit lu bon voilà donc euh, lu dul dal xam-xam bi dal wal ñu xam nga ñu yëkkati niveau yi dal comme sax yow bu dee jigéen nga sax boo amee sa doom ngay waxtaan ak sa doom booy waxtaan moom ne ko doom kaar xaar ma xamal la lii ak lii xam nga affaire bi nekk affaire boo koy mun a hmm, yaay foo xamee loolu nga ne ko hmm, xam nga yëkkati sa niveau sa doom di ko xamal ay mbir xam nga xale bi bu màggee am xel muus xam nga dina la jëriñ foo ko yaakaarewul woon marginal même ma dugal gëlawaar rek mu mu yeggali parce que il texe sax mais ça ça fuit ko

Euh, ça dégage de l'énergie positive comme booy dem màkk météorite ma lay wax ni de avec les égrégores ça dégage de l'énergie positive. Hmm. dëgg oh shit non non FBI la ñuy ñi ngi sax la ñuy woo wax ni magum FBI. waaye moom ah? Oh, c'est dommage. Ça n'arrête pas de fuir là. Hein. Donc, ce que je vais faire, attends, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler par euh, Messenger. Morgan, attends. par Messenger. Comme ça, nous déglouquons. C'est plus intelligent, je crois. Si on fait ça, c'est mieux. Parce que ça coupe. Donc, je vais l'appeler par Messenger. Comme ça, il va continuer son truc. Est-ce que je l'ai dans mes amis Est-ce que je l'ai dans mes amis Si je l'ai dans mes amis, part, je l'ai pas. Ça, ça va être chaud. Mais je pense qu'il est dans un de mes posts Facebook. Donc, on va passer par là. je vais essayer de le choper. Poste de Diouf, le grand, Latte le grand. Là, Comme ça, je Là, je vais aller dans son messenger là. Et je vais l'appeler. Parce que son truc là, il déconne. Mais Geloa, oui, en plus, envoyez vous mon message. Il voulait discuter avec moi. Je n'avais pas vu voilà frère comme comme comme ko day dagg ma ne xaaral quoi mon mooy comme ça au moins on pourra voilà donc où je te laisse euh, on t'écoute là tout le monde t'écoute tu peux parler hein. ouais donc bi bi loolu laa expliquer expliqué donc l'énergie positive c'est-à-dire égrégore dafa war a nekk ci suñu propre lac. ok pour nous mën développer c'est-à-dire énergie boobu muy dégage c'est de l'énergie positive. Mhm. donc du boo gisee parfois ni koy interdire boo xoolee même hein, maam yi ñu ci bëri ñu ci bëri. Mhm. par exemple boo xoolee ku mel ni maam Cheikh ibrahim Fall. waaw par exemple kuub la doon yor kuub. ak këll yooyu da nga koy fekk ci xam ak xeej. dëgg la. c'est des objets yoo xam ne c'est les premiers instruments yi nga xam ne c'est du positif ça va avec la nature. Mhm. déjà. Mhm. donc ñun ñu war a jël un moment donné xam ne affaire religion c'est c'est c'est quelque chose de très personnel. dëgg la. et que ñu mën a évoluer.

jàng am na am na ñoo xam ne seen xel yeewu na seen xel màcc na xam nañ lan mooy baax ak lu bon mais réer moo ci nekk. dëgg la dëgg la dëgg la euh, dëgg la. voilà Guelewar Guelewar dagguma la. waaw dagguma la. donc yow su ma la déggee comme li may faral di wax yow tu es d'accord pour qu'on démystifie l'aspect euh, des des des des xam affaire yooyu parce que man li ma ci gën a bloqué mooy li tax mënuñu soutirer l'aspect scientifique de toutes ces choses là. C'est parce qu'en fait, le, Sénégalais a tendance à le mystifier, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas Effectivement, parce que d'un côté, diabolisé, en fait. Mungok, voilà. ça a été voulu. Ça a mhm. été voulu, hein. Ah ouais. Ça a été voulu. Mhm. Parce que religion, il n'y a pas. Moi, judaïsme, moi, islam, moi, euh, bouddhisme, euh, moi, christianisme, nous, il faut am ben rôle pour nous jouer. Parce que ben religion, nous peut égaler, quoi. Mhm. Ben religion égalée, Donc, de ce fait, on tombe toujours dans un panneau. Mmh sans pour autant essayer de déchiffrer ou de comprendre parce que croyance la la waar. de la. comprendre donc c'est très difficile à manier ou à expliquer. Mm-hmm. voilà de ce fait que tey c'est au grand jour des personnes comme ou comme Johannes du génn de révéler au fait nit ñi aussi tamit na leen bëgg mais nous wax. waaw am si am ah. gars sont là Ils na là, ils fi là, ils sont moom franchement merci beaucoup ils sont vraiment ouverts. Et je pense que, voilà. le problème, moi, des fois, il euh, y a des gens qui sont agressifs, des fois, dans leur manière de communiquer. Et je pense que. Tout, ça manque d'ouverture, là. Et puis, des fois, même. Parce qu'à pour nous, il y a certaines choses qu'il ne faut pas. Non, c'est la liberté. C'est la liberté. Parce que tu connais le plein droit, mon pour reposer des questions, remettre en cause beaucoup de choses. D'accord.

mais c'est le nom typiquement africain. Ah. Bara, c'est le nom africain. Ah. Mais il faut que l'homme noir se dépasse par lui-même, par la connaissance. Dieu m'a essayé de arracher sa patrimoine culturel comme l'ai chien ah, <laughs> Et puis, man, man, côté, man, du côté de la Bible, j'ai plein de choses à raconter des fois, on quand gars, gars, ils sont, ils sont, ils sont obnubilés, quoi, parce que je retrouve ouais, les mêmes choses. Même les judéo Ah, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ah, c'est l'Afrique qui est à l'origine. Tout à fait, tout à fait. Un jour, def naa live di leen le carrément euh, ci Bible bi ma leen di le carrément gars je crois ils se rappellent Mais leen di carrément euh, ni ñu était là-bas, Laban ci ci carrément avec tout le rituel et tout quoi tout le rituel banque, carrément <laughs> affaire au grave excellent tout à fait tout à fait tout à fait mais le pratique boo initiation la bon la plupart c'est des initiations mm-hmm. au fait quand ça parle et ça relate aussi l'effet historique. Mm-hmm. si tu veux donc de ce fait que quand tu entends ça euh, africain est fasciné toujours par euh, par les autres ah, donc de fait après on a aussi le mépris. comme Tout à fait. On se méprise. D'accord. Tout à fait. C'est C'est qu'on essaie de réacquérir, mm. hein, de, refaire un travail pour que la jeunesse africaine mm-hmm. puisse aussi avoir ces moments de gloire. Mais ça passe par, tu, sais, pas, ça passe par quoi Ça passe par euh, le fait de vouloir, le fait enfin, de, démystifier, comme je te disais tout à l'heure, hein, euh, tous, mm. ces, tous ces phénomènes-là et de, de, montrer l'aspect scientifique de la chose. c'est par la science qu'on peut accéder à, euh, cette, libération. Moi, c'est ce que je fais ici, en fait. Ah. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, de leur dire que Sunyumami mm. n'était pas des sorciers ou des magiciens, c'était des, scientifiques. C'était des scientifiques. Nos des scientifiques. Mon blanc, les voir tout le temps. Parce que la première mm. chose que nous avons touché, ouais. hein, Kaba, Kaba, moi, frère, moi, je Kaba, Tout à fait. Kaba, moi, la roche.

Mm. Dieu Sao était la déesse des Laobé, mm. sculpteur mm. des dieux. Donc, ils ont falsifié l'histoire parce que Sao, c'est un nom typiquement peuple africain. Ah, ah, Dieu les Laobé, c'était. Dieu Sao était leur déesse. Dieu Sao était une déesse Laobé. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, le nom de, de, de Dieu, ça vient de là. Mhm, mhm. les gens ne font. les ne font pas attention. salut salut salut salut Salut. Salut, Salut. pire très fort dafa mhm. dafa carrément il est en Allemagne. Euh, il me parlait un petit peu de trucs là sur la kaaba et tout salut, xamanteni salut, mais mhm. li ngay wax rek li ngay wax mais. Mhm. mais excellent extraordinaire comme nous on de croyance parce que nous on est tous nés musulmans mais parfois la réalité on a tendance à le mettre de côté. parce que voilà c'est la croyance. Mhm. et que aujourd'hui notre peuple a été remplacé par un peuple lécoderme. notre histoire a été échangée a été falsifiée par un peuple qui n'étaient pas là avant nous. On était là avant eux. D'accord ah, je suis Donc, nous, dans mon ci benn affaire bu ñu nee par exemple Idrissa Seck nous, nous la fa pas je vais juste mën a une les comment ça se fait tous ces zones là ont des noms africains par exemple euh, euh, Palestine. Mm -hmm. Palestine c'est un nom typiquement africain Fal ak quand tu prends ces deux noms ça me donne Palestine. Palestine. gouvernement <laughs> africain faal ak Chine. Ah. beneen affaire bi am nga Kanaan Kanaan Kanaan Kanaan la kan ak an deux noms de famille. kan ah, an waaw waaw am na am na sama Ça sama benn copain bu tudd Kanaan mais Macédoine Macédoine xam nga nu mu tuddoon avant Macédoine Magdane la tuddoon avant c'était Magdane à l'époque Magdalénienne Magdane. et que les Macédoniens parfois même et l'Empire ottoman eux ils parlent même pas mais j'ai une voisine. Uh-huh. di da fay dox keroog dag ci ben personne de bouteille mënu ko lan la mënu mënu ko qu'est-ce qu'il y a Jam? Jam, c'est un. Euh, jam, Jam, Jam. Ah, ouais, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc, Macédoine, Magdan, tout dans l'histoire. Magdan. comme les le peuple français qu'on dit qui qui qui a. les Grecs là les Grecs ils ont lañ tuddoon xeres égal xees. xees mooy métis. Il y, a, il, y a, y a, ce peuple-là qu'on dit qui a, qui a habité la France bien avant euh, les Français, euh, les Gaulois et tout, machin, qu'on appelait les Magdalanéens. L'époque magdalénienne, ouais. ouais. Les Magdal, mais ah. même Alexandre le Grand, il est issu de, de, de ce peuple. D'accord, ok. ok ok ok il est macédoinien tu vois ce que je veux dire. mais carrément donc am na loo xamante ni bu développé Fofu, On mhm. a ay noirs des propres noirs am ñoo a sax dénigré. mais les ma c'est wax c'est des trucs plausibles Irak ça s'appelle Uruk. Uruk Uruk Uruk ça je sais. Ouais, ouais ça c'est vrai. D'accord. les les Sarrazins Saracens les Saracens. C'était des Sérèves, c'était un peuple Sérève. D'accord, d'accord, d'accord. Les Sarrasins, on les appelait les Saracens. Saracens, nous, après, même, il y en a qui disent que nous sommes Almoravides. Les Almoravides, c'est mhm. ça, dit Almoravides, moi, les Itouri. Itouri, moi, ils sans sont Touré. Berete, nous avons Itouri dans la Bible. Nous avons les Touré. Hmm, d'accord. Nous sur le fleuve du Sénégal pour aller justement conquérir euh, Maroc l'Espagne l'Espagne exactement les les excellent excellent comprendre Oui, bien sûr encore euh, même de discussion à moi aussi avec d'autres amis. Mm-hmm. parce qu'on parlait parce que nous pour nous, euh, voilà Afrique nous avons commencé à partir du sud du Sahara mais non arrêtez Nous, on a été envahis. maintenant Afrique nous si on fait pas attention à ça, mm-hmm. on va disparaître parce que. le nord de l'Afrique nous a été pris. tout à fait même en Afrique du Sud il y a les Africains tout qui se développent aussi qui se reproduisent. tout à fait donc nous, nous allons nous retrouver au centre de l'Afrique. tout à fait tout à fait donc avec voilà maintenant les gars, euh, trafic arabo-musulman le nombre de dégâts que ça fait. grave hein, hmm. castration viol hein, mais de l'autre côté comme l'étudiant Gaïron, ils ne ils se sont pas reproduits on ne voit pas leur descendance hein. D'accord mais par contre, ceux qui ont été déportés du côté de on les voit, Guadeloupe, Antilles, tout à fait. les îles, tout ça, on les revoit, on les voit. Mhm. Donc il y a eu une, génocide, tout ça. Mais une, perte une perte extraordinaire, hein, une grosse perte. demain, mhm. il y a discussion, polémique. il faut nous attention. Tout est dans nos langues. de l'humanité waaw waaw waaw ñun bi ñu taxawee pare moi moi moo Bakari moi actuel Palestine mhm. Bakari dara moi dara mooy tous les noirs noirs français ba jusqu'en Inde ñu naan les Dharma moo indi Darmanko moo indi Gaydar ñu ngay dégg mhm, mhm, le mot haram haram haram bi ngay dégg moom moo indi haram haram moi le noir oh, haram moi le noir D'accord, d'accord. Pourtant, j'avais un doute là-dessus. Mais dans mon non, je ne suis pas sûr. Nous, les gnomes depuis la nuit des temps, ils étaient les alchimistes des scientifiques. C'est eux qui pouvaient transformer la matière en or. Mhm. d'accord. Ils étaient jusqu'à Yémen, Saba et tout ça, ils étaient là. Mhm. On était là avant. D'accord. Donc, quand il y a eu cet, envahissement depuis Khambis en 100 000, mhm. quand il a oh bul daw bul allô Allô Allô Allô, allô, allô Allô allô, allô, allô. Allô. oui alors c'est parti un petit peu tu reviens t'es là ouais, le moment double appel quand, quand il y a eu l'envahissement de Cambus le roi perse ouais qui a brûlé la grandeur de notre civilisation en passant par Kaïdar. Et puis, je vais dire Kaïdar, Kaïdar, euh, Qatar. Nebuchadnezzar, Nebu Nebu Nebu où euh, tu parles d'Ar. Cambis, Cambis, il s'appelait Cambis. Non, mais tu as parlé du roi perse là, je, je, de. Oui, Cambis, Cambis. D'accord, ok. Le roi perse, il s'appelait Cambis. D'accord, ok. Cambis. Donc, en moins 100 000, ils a brûlé la grandeur de notre civilisation. Il est passé par Kedar. Hmm. Ok Donc, mon brûlé fof donc il y a le peuple qui a nous dans la forêt sacrée dans la forêt sacrée là où nous habitons aujourd'hui au Sénégal tu veux dire qu'il tu veux dire qu'il s'est attaqué il s'est attaqué mon il s'est attaqué à l'Égypte directement ou il s'est attaqué à l'Afrique de l'Ouest euh? il s'est attaqué à ce peuple qui était là nous étions là c'était le grand Mandé ça ah le Mandin d'accord ok ok d'accord D'accord. Le Mandé, le Mandé. L'empire du Ghana. Le Mandé, Momo, le Mandé, Momo mot de la civilisation égyptienne. Mmh. Moi, nous, même dans nos langues, on dit Mandé. On s'identifie toujours Mandé. On est des Bantous. Mmh. Nous, on Mandé avec Paul. Ouais, Mandé, Mandé, Mandé, Mandé. Voilà. Ah, d'accord. Mandé. Okay. olof bu wax daan ma Bantouat. Bantouat est égal à une langue bantou. bantou mooy bantou. waaw Bantouat. ko bantuwaat. waaw ah, ok waaw. d'accord donc nous sommes nous, nous, mi ngi ci sunu donc gis nga foofu noonu boo dégloo nga déglu bu baax y avait le dinka Dieng on avait même man ak El Hadj Samuel Zondo on avait on en avait parlé. Mhm. le dinka Dieng ak le pays des Madianites les Madianites Madianites moo indi Mandiang. waaw waaw les Madianites tout à fait. ñoom la les Mandiang ñoom c'était des Mandeng aussi mooy ñi sant Diagne à la base. ñu ñaa ay shérif lañ naar yooyu nañ naan naar jaañ naar yooyu c'est à la base des Mandeng te soose c'est ñoom ñooy les premiers ñoom la wax les les vrais naar mhm. naar yu ñuul D'accord. S'il il dégg shérif moi, faut moo indi shérif. d'accord d'accord d'accord S'il faut, moi, shérif a ngay dégg. parce que les ñooñu c'est nos enfants c'est nos enfants. d'accord d'accord Mais c'est avec le peuple qui était déjà là. d'accord ok ok man j'avais l'information sur le peuple serré et les bouts, ou le peuple serré qui habitait. Euh, qui était en Égypte euh, antique. Moi, j'avais, j'avais un petit peu ça. Après. Euh, Mais tout ça faisait partie du Mandé, je, je, vous dis. D'accord. Tout ça, c'était le grand Mandé. À l'intérieur de l'Afrique, la civilisation a prospéré à l'intérieur de l'Afrique avant Et après, est parti vers la Nubie pour remonter vers l'Égypte, voilà. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Donc, il faut que nous creuser, on va trouver tout. Mais par contre, il faut que je retourne dans la source. À ah, la source, moi, la seul moi, moi, mon seul arme, moi, langue. D'accord. Faut pas que ça crève, quoi. Faut pas que les langues. Non, non, non, non. Mhm. C'est une langue qui a été suspendue en l'air. D'accord. Mais par contre, c'est une langue qui a demeuré pendant l'histoire. Mouy Mouy et c'est Mouy Peul, Wolof. C'est des langues qui ont duré depuis des décennies, des siècles et des siècles dëgg la et et am na soxna bu may wax ne les gens du sud j'ai deux trucs hein après buñ mun a yokkal ay leeral. les gens du sud. Mhm. du Soudan ressemblent incroyablement aux Sénégalais loolu la wax. wa léegi xaaral fof lay ñew xam nga léegi li la wax ni ay mandeng lañ won dama lay ñew waxatal la léegi. waaw gis nga ñu dëkk ñu dëkk ñu dëgg mbaaw. waaw limu yooyu lu ñu leen di wax ay waaso lañ leen di wax. waaw dëgg la waaw waaso waaso waaw. waaw waaso moy zulu. moy waasulu moy zulu moy wasulu te ñoo ñep c'est des euh waay bu wax lolou gain Zulu moy wasulu wasulu moy waso, Sénégal. et les pratiques des Zulu et les lébous sont les mêmes Bakra Bakra ils sont là en train d'appeler Dieu Bak dañuy Bak. Bak wa Ra wa wa wa Dieu Ra. je sais je sais Ndaw Rabin Ndaw les petits les petits de Ra. Ndaw Rabin Ndaw wa wa wa. les rabim. dëgg la dëgg la donc tout est dans nos langues. dëgg la waay dëgg voilà donc il, a, il, faut, il va falloir mettre maintenant tous nos moyens. Ouais. Hein? Ouais. Pour essayer d'élucider maintenant l'histoire. Ah, Parce ah, que wow. dans nos langues. Parce que il faut tout pas est dedans. se fier, par de exemple, sur des choses, ça a été expliqué par d'autres. Mais notre histoire est dans nos langues. De gueule. De gueule tout à fait je te rejoins à 400 de l'autre côté tout a existé chez nous avant dans notre peuple parce que Dieu nous a créés nous sommes les fils et filles aînés de Dieu il a parlé avec nous avant de parler avec nous donc connaissait Dieu bien avant notre peuple je te rejoins à 400 voilà Ouais, ouais tout à fait tout à fait et puis même, euh, scientifiquement, euh, il y a des preuves sur ça. Et puis même là, étymologiquement, bah, madame, sur le... les wax ci les avec les wax la différence. non mais les laa comme li ngay wax bu baax. <laughs> Afrique du Sud pour induire les noirs en erreur. Ah. les noms africains que tu vas entendre c'est les mêmes les noms que tu vas entendre des sud-africains c'est les mêmes que tu vas entendre chez les lébu Moi, par Nelson Mandela on dit Nelson Mandela tout de boo sont déggee ça sont américains ou autre chose. Mandela Mandela Mandela Mandela Mandela. ndeela ndeela waaw ndeela ndeela ndeela wax nga dëgg am na benn gaay bu ma doon wax am na benn gaay bu ma doon wax mu ne ma boo xoolee waa Libye seen tur yi dafa naa euh, Libye maanaam euh, seen euh, seen origine ñu fa nekkoon waa maanaam ñu ñuul ñu fa nekkoon avant mu ne ma Libye waa lébu yi la lébu yi ñoo fi nekkoon lébu ay lébu ñoo nekkoon foofu libu lébu la li dem li dem li dem lañ ko tuddeewoon li dem hmm, d'accord li dem li dem moo indi libu moo indi moo indi Libye tëggaluwaay Mais ce que les gens ne comprennent pas, attention, parce que les toujours Atlantique. Non, non. Mm -hmm. c'était les pêcheurs, l'Afrique des les pêcheurs, tout à fait. Tout à fait. C'est dans l'Afrique que ça se passait. Tout à fait. tout à fait. Pas, hors de l'Afrique. Pas hors de l'Afrique. Dans l'Afrique et après ça proliférait. À l'intérieur des terres, parce que nous avons des grands lacs où les pêcheurs étaient dedans. De Tout à fait. Extraordinaire. Donc après, les, persécutions persécutions amées, je sais que les Dakar, les gens qui ont fait que ça,

Mon c'est un mec bon, il est à fond dans l'histoire de lébu mhm. comprendre que li ma lay mais man ak moom dañuy liggéey lu bëri di waxtaan lu comprendre D'accord. dëgg euh, aussi un autre ami Sobel Sobel comprendre nga. Mhm. ak Diouf la grand. Mhm. ñooñu c'est des personnes yoo xamante ne tey man je peux dire que ñooñu ñooñu mën nañ bind ñoom rek histoire du Sénégal. dëgg la Diouf la grand kay amul morom. xam naa ko bu baax. voilà mhm. tout à donc ñooñu mën nañ bind histoire du Sénégal mais cest à bu fekkente dañuy xëccoo ku nekk bëgg a jël yóbbu ko ci kaw. dëgg la duñ dem. te affaire ethnie dafa nekk lu récent. dëgg la si tu parce que am na lu jiitu loolu mooy euh, en Afrique il y avait pas de euh, kenn daawuloon jël ben œuvre approprié ou ko ni non on parle œuvre de de Pythagore wala œuvre telle personne et telle personne non non. deug la la science était partagée. deug la. bañ nañ ko mën nan dañ nan njàng jangal so moko ko lee. bersa daara ji boo ko beree da ngay jàngal ñeneen. waaw waaw c'est clair net. deug la doo ko xam xam-xam doo am paré dal dikoy koy denc. dëgg la dañ la xam-xam boko amé amee denc ko baxul da koy guenné deug la deug la voilà mhm. donc histoire lebu histoire euh, euh, waa waaso euh, maliens c'est le même peuple Mali Guinée Sénégal Burkina même peuple Gambie Même peuple même peuple même peuple même peuple bi soit toi tu me rejoins dans ma démarche dans ce que je dis ici depuis un an et demi presque ñuy def live may mm. live Euh, yokk nga ci yu bëri bëri bëri mm. mais philosophie bi nekk ci suuf moom laay wax fii moom laay prôné tout le temps mm. ne Afrique ñun ñëpp benn lañu. Mm-hmm. maanaam euh, nañu bàyyi di mm-hmm. wax di woowee sax ñu ni ay ñàkk mm-hmm. wala ay affaires yooyu. parce que ma wax la benn affaire ma wax la benn affaire non ñàkk mooy loo xam ne par exemple. tey nga am ils sont ils mais xam nga waaw xam naa xam naa xam naa mais c'est que c'est mais dama lay benn affaire. aywa bismillah euh, li ma la bëggoon rajouter mooy. gis nga tur yi ma lay wax nii nii. waaw ñun ñëpp benn lañ. Mhm. xam nga africain xamuñu Souleymane amal lañ xam Sele lañ xam Sele. Hmm. ñun lañ xam. d'accord Sele Sele Sele mooy maamu ñi sant Ndiaye. d'accord Sele Ndiadiane Ndiaye Souleymane ci alxuraan. Sele Ndiadiane Ndiaye waaw waaw waaw. waaw léegi ñun ñëpp Sele lañ leen wax ba ci Aley Selassie Sele bi daf ci nekk. dëgg la dompteur de Lyon ba ci Sunjata. ah Sunjata Jata Jata moo indi moo indi njaay moo indi jaata jaata mooy njata est égal à njata le dompteur. dëgg la dëgg la comprendre donc le dompteur mooy mooy li tourne le jaata donc jaata est égal à njaay jara est égal à njaay njaay est égal à silla njaay est égal à sele ñu sant sele ñu sant njaay ñu sant jara ñu sant jaata ñun ñëpp c'est la même famille. dëgg la Kolo waay comprendre nga. Kolo naa sax dégg naa sax Diop mooy Traoré. Diop sant Diop ñooy Traoré. Traoré waaw loolu xamoon naa loolu moo tax ñu naan ñoo loolu moo tax ñu naan danak waali wuley ñaay. dëgg la danak waali. Mm. waaw danit ñoom la ñuy wax danit. dëgg la. waali daan di koy dégg. dëgg la la dëgg dëgg la dëgg la. ñu naan leen les danit. dëgg ñu leen wulee ñaani gañ. mu lay ñaani gañ boobu mooy c'était des des chasseurs ñoom comme au Mali am nga ay Komo les Komo au Mali. Mm-hmm. les Dosso. Mm-hmm. c'est le même peuple. gis nga Afrique fi ñu nekk noon ñun c'était foofu la ñuy Côte d'Ivoire fi ñu dëkk ñu Afrique tey. Mm-hmm. Afrique de la Côte d'Ivoire moo tax ñun la ñuwaalo gay naa ko daan jël. ñay woo bu daanoo ñëpp dañuy ñëw jël seen wàll parce que tonton la woon parce que xiif sonaloon nañu waaw ñay yi fa nekkoon lañ doon dundee. waaw attends ñi naa ko daan jël. léegi am naa benn question am naa benn question ak ah. baal ma la maa ngi jégalu ah hmm. waaw. Euh, léegi yow suñu tur yi suñu turu dëkk yi maanaam par exemple boo jëlee ñu naan Côte d'Ivoire ñu naan Sénégal euh, ak euh, Cameroun.

Euro est égal à Paul. L'euro mhm. est égal à Euro. Euro est égal à Yuri. Mhm. Ok. Donc, il faut que nous attention. Parce que si nous développer, <laughs> Non, non, mais t'es bon, toi. un bon, toi. Mais. Il y a pharaon. Ah. Hein, il était une pharaon. Euh, euh, en Égypte dëgg la d' accord. comprendre nga. Uh-huh. voilà donc yooyu yëpp dafa nek yo xamanteni ne ah, artiste moko mom moom. la mais ñun xamut xamatuñu kan lañ doon xamatuñu fan lañ jógee xamatuñu sax fuñu lan lañ parce qu'on est tombé dans la barbarie. En fait, on est tombé, on on pire, on est en train de devenir des locodermes, en fait. Voilà, Donc, c'est d'autres personnes qui viennent nous, nous, nous, nous, expliquer notre histoire. Non seulement ils nous expliquent notre histoire, ils nous volent notre identité. D'une autre manière, parce que c'est eux qui ont vaincu, c'est eux mmh. qui nous ont vaincus, c'est mmh. eux qui ont gagné la mmh. guerre. Mais ils vont écrire ce qui les arrange. Et, et, puis on est en train de devenir la plupart. Bon, nous ça va, voilà, nous xam nga ñuy une bonne prise de conscience, mais la plupart d'entre nous sont en train de de devenir des locodermes Amna ben borom xam-xam bu ñu nek Congo bu kay wax bu tudd Mumfu Kibangu Ben na ben livre euh, buy buy expliquer lolu di expliquer carrément ni dina am ben bëss bo xamanteni ni nit ku ñuul dina dem mhm. nek nasaran carrément et moi c'est ce que je mhm. constate en fait damay gis ay nit yu ñuul yoo xamante ni mais ils ont plus l'âme, ils ont l'âme carrément locodermisée. Ils ont l'âme blanc, ils ont l'âme locodermisée. Madame, Son âme. C'est ça, parce que nous, même si nous a Donc, formation, aliénation, xamati fan la pour mëna pour suñu oh. mais africain. Mm-hmm. sénégalais. Mm-hmm. ku ci bëgg poste wala nga bëgg concurrencer fenn. foo nga mën làkk tubaab da ngay dem ñaanlu dugg ci xamb yi sangatu wala nga uti sëriñ mu ñaanal la. mais mais bu fekkente ni defuñu ko. ñu hmm. avancé mais ku ci dem ci xamb yi sangatu dem uti sëriñ mu ñaanal la. Hmm. yaay jël paie mais loolu moo tax ñu bannirloo ñu nag li moom. parce xam nañ ni face à la concurrence ñooy jël paie. donc mais mais donc ku ci bàyyi loolu noonu ku ci ni moom gëmul xàmb yi wala gëmul sàngatoog yooyu noonu mhm. ah mhm. du dem fenn mhm. du dem fen ñi fa raw ñëpp su sëñ Fall wax na ko ah nee na suuf bu sudantee dañ koo jal dëgg la de waaw donc li ñu moom li ñu moom nag man du ma ni kenn bàyyi la nga nekk waaye li ñu moom nañ ko jëlaat. wallaahi tallaahi. je te le jure nañ jëlaat parce que tey bu fekkente ni da ngaa bàyyi li nga moom. Hmm. dem fekk keneen tamit kooku di nga ko fekk mu ful fulla ju mat sëkk tey li mu moom moom. waaw ah waaw moom la Johannes wax léegi nee nii nee nii <laughs> mais est-ce que mën nga confirmer donc lii donc yow mën nga confirmer que on est en guerre permanent et perpétuel. On est en guerre, e-, effectivement. On est, nous sommes en guerre, là. Yo. Nous de sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et que la, guerre, la guerre a commencé depuis plus de 4 siècles. De gueule. dëgg la comprendre nga. Mm-hmm. mais ñun ñun tey li ñu ara li ñu chance bi ñu am mooy. Mm-hmm. ñi ñi mën a bi contre ñun. Mm-hmm. ñooñu dañu ñoo jàngal ñoom ci seen école. ñu dégg seen làkk. la mën a bind seen bind léegi. boo jàngee foofu ñoom seen école yi ba génn ci. ba pare boole ak sa làkk bi nga la cee naxati. ah dëgg la. nag boo toogee ñoom bu ñu waxee di nga leen tontu. waaye bu say mbokk waxee tamit di nga leen mën a tontu. dëgg la. ah. dëgg la waay léegi nag boo toogee après foofu ngay toog nga ni waa léegi li mooy pour li mooy contre. Mm-hmm. Ah, li mooy pour li mooy contre xam nga lan moo naxari. Mm-hmm. Hmm? Mm. ñu ne la ñu léegi yooyu les premiers hommes les africains ils mangeaient dans ci ay grottes de dëkkoo. ay chasse cueillette lañ doon def affaire <laughs> effectivement on vivait de la chasse et de la cueillette. dans la parfaite harmonie on connaissait la. avec la nature les lois de Dieu bien sûr bien sûr tout à fait. tout à ah, fait Ah, léegi nag loolu noonu bu fekkente ne yow Africains, yi intellectuel comme ñu nane les intellectuels ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom ñoom lañ déformer leur cerveau. Mhm. ñooñu nag man les intellectuels ñoom laay wax les déformer quoi. ah ouais ah ils sont plus africains dans l'âme. dëgg la. waaw ils ont été déformés. dëgg la xam nga léegi nag ñooñu noonu tey ñooy ñëw di donner ay leçons. aux autres nan la yow sauvage nga rek. boy la lekk ni nga war a def da nga war a lekkee kuddu.

te man loolu dama koy confirmer waat xam nga tax man la. ah loolu gars dañ koy bañ a gars yi ne leen musul. kii de wax rek dama lay wax dama lay wax. Hmm. dafa am benn salaatu ala nabi boo xam man dama ko doon def. waaw. mu ngi tudd allahumma salli ala sayyidina muhammadin. Hmm. abdika wa nabiyika wa rasulika. Hmm, ka ka bi du ñëwaat tout temps. mais papa yi bi abdil la tuddoon abdil mooy abdallah. ñu ni abdika wa nabiyika wa rasulika. nabi ummi wala alihi wa sahbihi wa salim hmm. waaw léegi yooyu noonu yëpp boo koy dégg. Hmm. nga nekk borom xel sa xel di màcc. tu n'es pas aliéné. Hmm. war nga mën a am honnêteté wax kat ni ah kii li mu wax la parce que Ahmed Khalifa Niass moom kenn gënu ko bokk ak yonente bi parce que surtout yonente bi la. waaw waaw waaw c'est que paa bi dafa a doy doy waar ci ay propos rek mais des fois

la woon. ñoom ñoom ñoom pour ñoom ñoom pour ñoom yonent bi naar la ci xeetu naar la. Omar déjà Omar Omar Omar Omar bun xatab. waaw Omar séeréer la woon Omar séeréer la. déet waay. xatab waaw. buun buun da koy dégg ba suñu suñu sant yi amoon na ministre bu sant buun Abdoulaye. waaw buun John waaw waaw man pour man mooy benn rek wala. buun mooy benn. d'accord. d'accord comprendre nga. léegi gis nga moo tax man la aspect bi ci nekk dafa doy ba nga xamante ni tey africain day refuté

man waxna naa leen waxna yi lu nekk ci ci li xam fan la ko xamee fi la ko xamee France te en même temps. Mhm. ay nit ñoo xam te dañ nekk Sénégal ak Mali dama leen di contacter ñu may wax. parce que man dama fi ma déclic bi fi mu commencé dama dem musée du Louvre dañ ma fa interdit amatuma droit dugg benn musée France il y a de cela 6 ans ou 7 ans defe naa. dëgg la ok ok. amatuma droit dugg ci musée j'étais interdit dama dem musée musée du Louvre bu mhm. nekk France. Mhm. parce que benn tubaab laa jàppanteeloon.

amul ben africain bo xamné mo moo war expliquer yeen ngeen def vous vous substituez à la place des africains pour nous raconter l'histoire c'est extraordinaire. Mm. man je veux voir un responsable. Mm, mm, ñu wax ma les jeunes bougent pas je veux voir un responsable responsable ñu mort wax après ñu leen woy foutez le dehors. eh. affaire bi daal commencé après nag. voilà j'ai eu aussi pas mal d'amis yo ñom aussi ils étaient calés dans l'histoire d'accord xam nga surtout les lébou comprendre que j'ai aussi un ami lébou comme qui ma lay expliqué ni Sami M el Elzon Ndoye après par la suite j'ai fait la connaissance de Sobel ak Duflat Grand aussi tamit c'est-à-dire combat bu ñuy mën la c'est pas contre euh, rien du tout mais dañoo bëgg approprier waat notre histoire notre histoire mais tout à fait xam nga tey ku sañoon yonente bi sa famille lay bokk je suis dans la même démarche man c'est pareil tey ku sañoon Mouhamed sa famille lay bokk bien sûr wa salaam ku sañoon tey sa famille lay bokk bien sûr comprendre bien sûr donc nag man bu ma demee ba commencé comprendre nag naa ok

voilà donc ñun xam nañ. waaw dëgg la xam nañ. xam nañ léegi nag am na loo xamante ni foofu noonu désert la waaye nag ñoo fa ñoo fa njëkkoon a dëkk avant kenn di fa dëkk. waaw leer nga wax. ñoo fa njëkkoon a dëkk avant kenn di fa dëkk ñun ñoo fa dëkkoon ba Inde. mais Bouddha rek Bouddha Bouddha. Mm-hmm. Dharma Bouddha lañ koy wax. Mm-hmm. Dharma lañ koy wax Dharma mooy le noir foncé. dëgg ñun ba ñun suñu làkk am na ñoom nag Dharma koy liñ leen wax naan Dharma koy. dëgg la à fait. Ah. ah donc am na ñoo xam ne misaal mooy jeune jeune jeunesse. tout à fait tu sais quoi tu sais quoi Gelawaar baal ma dagguma la encore une fois euh, man je veux t'inviter spécialement une prochaine fois. nga gën a yaatal ñu gën a yaatal parce que dama la yéex xam malheureusement. et euh, mm-hmm. puis voilà quoi comme ça ñu gën a mën a. waaw ci <laughs> ou terre plate wala terre mais man je me dis que gis nga film Avatar ça veut tout dire Avatar man quand j'ai regardé Avatar. waaw. Et là, vous comprenez, parce qu'Avatar, ça veut tout dire. Parce que là, vous voyez les planètes, comment elles se sont succédées. Et que quand il y a eu des problèmes sur autre planète, il y a d'autres planètes qui sont venues au secours les des avatariens. Ouais, ouais. Et que nous planète nous superposée à d'autres planètes. je ne suis pas dans les ou théories de, par exemple, Terre plate ou Terre creuse. Mais Tesla, au fait, j'ai beaucoup suivi Tesla. Ouais, il dit quoi et que là, c'est la science. Parce que bah, Antarctique, tu vois, au pôle sud. Ouais. Donc, il y a, eu une civilisation aussi. Hein. Ouais. <laughs> Donc, voilà, ça aussi, c'est des choses à approfondir pour que jeunesse africaine Parce que nous, on, ne sait rien de tout ça. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses, c'est la science d'accord, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Mais voilà, si tu veux, dans aussi, tu connais des personnes qui sont beaucoup plus calées sur ce domaine. Non, mais amna amna mais dama lay ñu wotante et tout. On va discuter. Mm-hmm. Puis nous choisir un mm-hmm. thème pour jeudi prochain parce que les apprécient beaucoup hein. Mm-hmm. sont impressionnés là. Et puis, je te mm. remercie beaucoup. Et euh, Mantamine, je te remercie de ton. Non, de ton pas intervention. Pas, parce que tu as une li wañu suñu gëm gëm dara. Non, dara, dara, dara. Yo correct dara. Mais ça veut pour un an, pour am, amu nit ki, li daf koy soulager. Deug la. Mu xam parce que lepp ci suñu lak la nek. Gis nga ah. dafa am luma dafa am lumay jàngale fi moy euh, par exemple euh, le fait que l'ADN euh, se mm. régénère selon l'information qu'elle reçoit. C'est-à-dire que

donc euh, tu matière bi ñu mon frère la roche. Ah. Ah. il a bien quoi. Hum. on parlait aujourd'hui c'était sur l'hydrogène surtout. et euh, hum, hum. donc euh, on a bien bien bien bien bien fait mais bon voilà quoi. anyway en tout cas le d'ici demain ou après demain comme naa week-end

Mm. Rassure-toi. Bah, sur les là et tout, tu vois. Et euh, mm. on n'a pas de, de, de, sujet. c'est pour des futilités. Donc ça sera jamais ah. pour des futilités. Nous, on est là. Vraiment, gars, nous Ça fait un an que nous Justement, pour pour nous, ba tas ba fële tas Saba tas ah ba egypte tas mhm. les premiers migrants yi ñëk ñëw Sénégal mhm. ah ñu ngi joggé ah Misra Misra yi moy Égypte Misra yi mooy Égypte tout à fait mhm. parce que xam ban pharaon moo ne fa dàqee woon euh, attends ma wax la ko attends paté Lamine moy pat pat Ptolémée paté Lamine moy Ptolémée Ptolémée wax naa ko fi waay waay j'avais déjà creusé ce légui paté Lamine bobu bu ñu leen dàqee amna ñu jógee aussi du côté euh, jógee wu ñu ñi ci kaw lañ jogé ñu jogé de l'autre côté. Mm-hmm. côté est bi. Mm-hmm. donc ñi jogé côté est bi ak ñoom ñoo ñoo njëkk créer les empires euh, les les grandes euh, les grands empires au fait bo xolé mm-hmm. muy Ghana Ghana mo jitu après Ouagadougou. légui bi ñaar empire yu tojee ci lañ ko bolé def ko empire du Mali. comprendre nga mais bien avant ça amoon les Bafour les Bafour nous ñoo nekkoon au nord côté Maroc bi ak Mauritanie bi ci kaw. avant mm-hmm. Kana les Bafour nous ñooy maamu mamou ñooy mm-hmm, mm-hmm, comprendre tout à fait voilà les les Bafour yooyu ak ak Soninké yi ak Soninké yi ñoo créé l'empire du Ghana. dëgg la limpide. léegi Ouagadougou mooy beneen côté bi mooy fi Burkina nekk ak actuel Mali. nous ñoo ñoo c'était les Mandeng. Mm léegi boole ak les peul yi nga xamante ni ñoom ñooy pëlu fulaadu yi ñuy wax ci tey. Mhm. comprendre nga. Mhm. ils ont créé l' empire du Mali. Mhm. te empire du Mali nekkul fi Mali nekk actuellement. lu bëri dañu foog ne actuel Mali bi la non Koumbi Sali moo nekkoon capitale Koumbi Sali te Koumbi Sali mooy actuel Guinée. actuel Guinée bi ñu ngeen di gis moo nekkoon capitale bi Guinée Conakry moo nekkoon capitale bi. donc Gambie Gambie dafa nekkoon une plaque tournante aussi ci ci empire du Mali donc Sénégal y compris et c'est pour ça qu'en Sénégambie, on a les plus grands sites de mégalithes de l'Afrique. Hein. Exactement, exactement. après un on s'est dispersé en résumé le Toubab, il n'a pas fait de venir en Afrique au Sénégal par hasard. C'est vraiment pour détruire toute une civilisation et pour détruire la mémoire de tout un peuple, en fait. Mais hey, de, de, de l'Ouest jusqu'à l'Ouest, hein, le Soudan, actuel Soudan, le Somalie, parce que le Mali le Somalie. Oui, c'est pareil. Mais tout ça faisait partie de l'empire du Mali. Tout à fait. Nous devons comprendre. Mmh. Donc, bon, les colonies, nous euh, Soudan, euh, l'Afrique soudanaise. dafa am dafa am sax benn way bu lébu di way Hmm. Euh, laayeen yi ñoo koy wax sax dafa am benn sikar hmm. bu ñuy naan hmm. waa soodaan ki ngeen yaakaar moo di bàyyi laay ko koy maami exactement tu vois soodaan boobu noonu waa soodaan boobu mais soow boobu léegi ça revient au saw waa en fait waaw mooy mooy saw bi ça revient toujours sawdaan am na ñu naan sawu mais sawu daan boobu noonu mooy boo ça revient toujours ça revient comme ni ma doon wax ci affaire euh, Arabie Saoudite bi mais merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup yow dinañ mm. jëlante inshallah. on va on va échanger on va planifier il est intéressant ok aussi il va dire aussi beaucoup de choses sur l'histoire de vous. Inshallah. temps parce que là on est déjà sur les 3 heures et tout mais euh, mm. dinaa ko woo ñu jeudi prochain def benn live ma dugal la dugal ko comme ça nga gëna a yok yokk yi quoi parce que là ah, franchement c'est dugub bi intéressant trop trop trop machallah Il y' a pas de souci ma Il y' a pas de soucis. maa lay jaajëfal waaw ñoo far merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup voilà bu fi tu vois merci beaucoup. All nooru ça c'est un des meilleurs lives que j'ai fait ici là gars j'espère que vous avez partagé ce live là. Voilà, c'est un des meilleurs lives qui s'est passé depuis qu'on a commencé cette année. Hein. il waxante dëgg ah, live na trop bëri na ay trop mais bi mom Youssou Youssou Diop maa lay ziar live il bëri trop neex na trop mais euh, là Geloar mom il a apporté euh, franchement euh, hein donc en gros comme niñ fa yag di wax rek li ma ça confirme man j'aime bien quand les gars ils viennent ils confirment quoi c'est extraordinaire donc

live ñi def yu bari depuis un an tout ce qu'on disait ici, ce que je vous disais sur la mélanine, ce que je vous disais sur vos ancêtres, ce que je vous disais sur ce que vous êtes, euh, ce que je vous disais sur l'ADN, ce que je vous disais sur la spiritualité, les ancêtres, hein, le monde spirituel, etc., etc., etc., sur les pièges linguistiques, sur les pièges, euh, comment s'appelle, euh, que le Nasseran nous a posés partout. Rollen Life depuis le début. Rollen Life depuis le début, ça fait un an et demi. là en quelques minutes il a confirmé tous ces dires-là hein, pour que nous ñu en fait soit il ndeyu mili humilié. donc ce n'est pas une façon de dire euh, que nous ñoo gën nous ñi ñoo gën fépp ñoo gën de se galvaniser hein, alors que nous sa bopp loolu boo wax te sa ça n'a aucune importance ça vaut rien nous fi nekk que la mélanine si la mélanine ça alors que tu n'as aucune maîtrise de ta mélanine parce que la mélanine, faut l'activer, faut la connaître, faut le savoir. Et ça passe par la connaissance de soi-même. Parce que mélanine, de façon l'information. De façon le mon soleil les rayons du soleil, c'est de l'information qui rentre dans ta peau. Donc la mélanine synthétise les rayons du soleil. Donc rayons du soleil, il y a information là aussi. À mon live, vous fait expliquer Donc les amis, vous euh, alors là c'est extraordinaire. Vous en fait, nga gis ni yi ne dañuy parce que nit ku ko ñu dem na non dañu xam ñi ngeen doon leen wax ñi ngeen doon leen may ngeen xam ngeen même possibilité noy bay jéem a delluwaat parce que xam en fait vous êtes vos ancêtres comme ni ko Johannes euh, waxee sànq euh, confirmé ko ndox bi nekk ci ñun ndox bi nga il a plus de des milliards d'années donc en fait monaco, en fait ce que tu veux dire par là c'est que nous sommes nos ancêtres am confirmé, mais oui effectivement nous sommes nos ancêtres nous sommes nos ancêtres donc le fait que tu peux réveiller ta mélanine réveiller justement euh, ta puissance à travers le troisième œil ah yeewu loolu le gars xam ils sont super puissants et ni ils sont très proches du créateur ils sont très proches de ce sujet bi ñuy wax l'hydrogène dama depuis quand on est là sur terre kan ñu wax mënul wax nit ku ban instant fi sur terre on n'a pas de date jàpp ko kenn amul datu nit ku ban moment ban waxtu six ans dix mille ans vingt mille ans kenn xamul anthropologie, archéologie, ils font des recherches partout, ils font des découvertes partout, mais ils ne peuvent pas vous dater. Moi, je ma un jour presque mon entre guillemets euh, c'est un être c'est un extraterrestre carrément parce que à nit bu mun wax yow ça confirme ta puissance ça confirme ce dolé, ça confirme euh, bari ça confirme ce xam-xam parce que limite mon ni est-ce que vous avez ay jinne sax jinne yi ñuy wax ni vous avez jinne ils sont faits de feu et tout <laughs> je sais pas quoi mais en tout cas yende, de ah yéen a être yu spécial ci aduna bi nasaraan bi chinois bi arabe beeg ñeneen yi borom der yu weex yi ñu leen fi. Té lolu dama ko yag wax ah Chini Chini Chini Touré mën na leen ko confirmer ça fait des années qu'il me connaît il me connaît dans ça dama leen ko yag wax ni leen vous êtes des êtres exceptionnels Té lolu euh, sama xarit Guelwaar tey avec tout ce qu'il nous a apporté comme information man dafay wax rek saa yuy wax ça fait tilt dans mon cerveau à chaque fois qu'il parle j'ai des connexions qui se qui se font par rapport aux choses que je sais et et, et là là instant bi may wax ak yéen nii sax y a y a y a y a des choses qui s'éclaircissent dans ma tête yoo xamante ni c'est extraordinaire tey su ma tëddee du ma nelaw dinaa nekk di def ay connexion ci affaire yu bëri ba nga xamante ni euh, voilà live prochain bi ñuy am dina doy waar live bii nii su ngeen ko partagé wul wala bu ngeen ko joxul xalé yi wala bu ngeen ko partagé wul ba ba ba ba ba gars jot ci c'est pas pour moi de mais def leen ko ngir yalla ngir yeen ak ak seeni xarit ak seeni dom prenez ce live là partagez le wo leen seen copain ne leen ñew leen ngeen jël euh, euh, euh, live bi ngeen déglu ko wo leen seen xarit yi nga xamante sax ils ne sont pas intéressés par tout ça ne waaye déglu live waji c'est pas pour me faire de la pub à moi mais ngir yalla xam ni information yi c'est tellement vital c'est tellement crucial que nous nek que garder ce Facebook Nous ko jox ko nous tu vois mais mais <laughs> la terre n'est pas plate <laughs> il est conçu. là arrête non mais je suis sérieux c'est à part ça à part j'ai jamais fait de live sur la terre plate hein, donc euh, tu vois tu peux enlever j'ai fait un post Facebook mais pas de pas de live mais par contre Gelowar, là, il a confirmé beaucoup de choses qu'on a dit ici. Tu vois Donc, il euh, y a xam quoi man wax a de te il est exceptionnel il a confirmé beaucoup beaucoup beaucoup de choses dont on a discuté ici tu vois euh, a xam a lu ngeen bëgg ak information yi normalement live il y a nekk sax en prime il y a nekk ci télé yi euh, si ma da ngeen a def regroupement si a yéen ñu ko war a doxal ba teg ñu ci ay bërëb ba ñu ñu mën a gisee man Johannes Gelowar euh, ak ak yeneen gaa ku mel ni Diaz ak Diaz Rif ak keneen ak keneen ak borom xam-xam yi ak mel ni Cheikh Oumar Diagne ñu ñëw toog ci benn table wala benn conférence gars yi di ñu déglu ñuy waxtaanak ak ñoom kooku yéen ko mun a organiser yéen ñi nekk seen dëkk yi foofu par exemple yow fi nga nekk euh, Lika Keita yow fi nga nekk mun nga mun nga mun nga organiser loolu organiser ak say. say copains yu nek fofu wala copine yu nek fofu ngeen ñew ngeen inviter ñu euh, man Cheikh omar Diagne Johannes ñu jugee Allemagne man ma jugee Toulouse mom mu jugee Sénégal affaire yoy ñu dajé benn bërëb pour ngeen waxtaan ak sen sénégalais yi nek fofu quoi yeen dal yéen mëna organiser lu parce que ñun tamit mënuñu def lépp. tu vois nous on fait ce qu'on peut man déjà il faut que je m'occupe du matériel pour mun leen defal live bu correct ah Fa Diallo mi ngi ma ci jàppale côté bobu tu vois, donc euh, euh déjà, droit on, on, avance de ce côté-là. Parce que j'utilise mon, mon, propre matériel pour pouvoir faire des lives pour que Mounlen donne un message. Euh, peut-être peut-être j'aurais pas euh, d'ambition pour acheter une autre caméra et tout, voilà, faire de non. Donc, dafa melni yeen ci seen bopp ñi ñuy seetaan yéen ñi ñuy bëggee yéen ñi bëgg xam-xam bi di ñëw yeen ñi fi teew tous les jeudis euh té xamné ñun buñu ñu defatul live aussi yoy du mëna euh, affaire bi du mëna dial yéen a aussi fi ngeen nekk ngeen xaar ma organiser avec mes copains qui sont là wala mes copines wala sont yi fi nekk bu dee Londres nga nekk nga organiser avec les Sénégalais les Maliens les Africains qui sont là-bas nga leen dam leen di invité trois quatre Sénégalais wala 3 quatre nit yoo xamante euh, ils ne voient pas qu'ils sont Sénégalais nous on voit que man je me définis en tant que mélaniné je suis pas là euh, me bloquer. Sénégalais là, bloquer, foufou. man je suis tout hein. je suis wax naa leen ko bu ci label. Beaucoup nga définir ma en tant que chimique beaucoup nga définir ma dara man faruma aw ma ku ma jiite aw ma ku voilà man je suis anti label dama ko yàgg a wax fi sama live néna man je suis mélaniné lolou lay définiré sama bop voilà su su weesoo loolu sax man je vais te dire carrément que man leer la ci bir yaram jeex voilà donc euh, yéen a mën organiser lolou quoi def ba ñu ñëw seen beurep yoyu pour nous a sans que nous fay sans que ñu machin mais kon ñu jox euh, de quoi nous déplacer de quoi nous nourrir ça nous suffit parce que nous on le fait justement pour se réapproprier notre histoire voilà affaire Bidal, euh, quoi je suis le fruit de l'univers exactement Johannes c'est ça donc euh, nous c'est ça notre boulot c'est ce qu'on veut faire c'est pas pour gagner de l'argent bëgguñu kenn fay ñu buñ ko def entrée buñ ko def dara mais nañ ko def ngir yalla ak africain yi am fierté ci sen bop am fierté ci yi pour mëna taxaw pour que bu bi taxawé dila jaay yenn yi wala bu yenn intellectuel yi taxawé ngeen mëna am ay argument yu ngeen a sen ba duñ leen sax parce que ku leen gis sax xamni vous êtes plein d'informations parce que information boko des choses, yoré bu mu fess yow day feñ ci sa kanam day feñ ci sa démarche Bo taxawé amna noy taxawé nini nit dañuy gis ni ki amna lu nek ci mom loolu xam nga lan la information information si biir xoolal information être en formation tu vois information information être en formation lan lay formé information da lay formé loolu la bëgg wax fofu quoi donc du coup pour que ngeen xam bo nekkee nak tu vois un un un gars ba nga xamanteni il a le savoir ça va se voir dans ton visage et ça va te voir, ça va se voir dans ta façon de parler et de comporter Tu bi kenen bi naar bi bu lay xool jox du ko tay. parce que ça se voit Yen, mélanine mo leni jox ben puissance ba xamné aura bu graw la leni jox la mélanine le savoir de soi te fait dégager un aura ba nga les gens le sangoku, les bi animés, gis dessin animé euh, manga yi sanguku ak affaire yooyu bu ñuy def seen bulle yooyu di leen entouré ay aura yooyu ñuy am puissance xam nga ba à des centaines de kilomètres nit ñi bu des dox sax gars yi dañ parce que sentent l'aura à des centaines de kilomètres ou à des centaines de mètres c'est ça en fait quand tu as l'information quand tu es bourré d'information nga xam affaire boobu mooy dégager aussi, yow et les gens le sentent Faut nek ci diggu nit gars yi dañu putain toi tu dégages quelque chose ils vont tous te le dire c'est pas pour me jeter des fleurs je sens man dañ ma koy wax souvent tu dégages quelque chose xaw ma yo la yow ni ngay lu tax ngay fukki sa dënd bi affaire yooyu le kok, nak, man taxaw la damay dem di tagat sama yaram donc su ko defee dafa am jëmu djumay may taxawee te am na lu may yàlla may ma xam ba tax na euh, da nga koy gis daal ci ni may wax ak yow rek doo ma yab tubaab munu ma yab tubaab munu ma nekk ñu ci. bërëb may wax ak yow man maay nekk ci biiru biiru ay diggu tubaab ñëpp nekk ay tubaab man rek ma nekk fi nit ku ñuul mais man rek la ñuy déglu ñi xam ñëpp xam ba Sénégal xam na ne loolu man rek la ñuy déglu parce que loolu dafa yàgg nekk ci man bi may tout tànk ba léegi sa a toujours été en moi bokk naa ci gars yi nga xamante ni ñoo ñoo yóbbu ay ay ay ay ay tubaab Sénégal ñu may liggéeyal topp ma ak ay caméra di ma liggéeyal gars yi ñëw ma ñëw ci benn nettali woon naa leen ko un jour ma dellu ci waat rek c'est pas pour me pour me galvaniser ngeen baal ma je suis pas dans l'ego hein. c'était juste pour vous donner des exemples Euh, madame ci benn restaurant Madame dem si restaurant ben sama ben mbok di ma jéem a tuutal foog en fait ma ñëwoon pour pour surga touba puis quoi xamuloon ni ma maa embauché touba bi tubaab bi man la ñuy parce que pour moom amul abouti di gis ay nit yu ñuul yu liggéeyal ay touba yu yu yu ay touba di liggéeyal donc mom pour moom man maa dem surga tubaab quoi donc mom sax dafa bi mu jalé commande dafa dem ci tubaab bi jël commande tubaab bi yëpp boo jël commande tubaab yi après mujjee ñëw ci man euh, laajuma sax sama commande alors que man maay fay man m'a fi indi tubaab yi man maay tubaab yi man lañuy ñuy liggéeyal quoi ils étaient à mes ordres té loolu gaan bi man j'avais carrément j'avais j'avais 20 ans quand je faisais ça donc euh, xalé bu ndaw la woon te ay punkalu tubaab ñoo ma doon parce que j'ai toujours eu xawma fuma ko jëlé nak peut-être xamna ci deret bi la man j'ai un sang ba nga xamante c'est un sang royal donc le sang royal qui en moi fait que euh, voilà moy lolu amna yo yoo duma du ko du ko voilà kat la quoi donc voilà quoi xamna fofu la mais lolu noonu nek ci man mun na nekk ci mi ngi ci gelawar mi ngi ci Johannes mi ngi ci Kanaan mi ci ci ci ci ñi nek fi ñep di ma xamna xam mi ci yeen sinon du ngeen fi ñëw di seetaan euh, loolu la bëgg mu tass xam nga ñu on est pas des merdes quoi xam nga tubaab bi dafa doy mu ñuy tek comme des merdes parce qu'en fait on a perdu le fil de notre histoire et du coup on a oublié et puis on a été formaté dans leurs écoles xam nga loolu motax ñu on est devenu un peu des aliénés certains sont devenus des aliénés fof loolu tax mu yàpp ñu loolu tax si yàpp len boy wax sax mu nan lo xam nga nasaraan mo wax leen fa leen lay njëkk a di wàññee mo wax jox l'en secret boobu loolu dama leen kay jox xam naa sax ñu bari constater nañ ko bu ngeen di xol nasaraan ak ku mënti do nasaraan bu mënti do na ah, mo xam bu bu góor bi la bu mag bi la pa bi la ak bu mënti non yeen ñi nekk tugal bitim rew yeen ñiy jëflante ak bu ngeen di xol li leen di njëkk a wàññee bu ngeen di wax mooy tu parles fort boo xoolee sax boo demee commissariat wala nga dem police wala ngay jëflanteeg militaire wala gendarmerie wala peu importe nga am dëgg wala nga ñàkk am dëgg balaa ngay ubbi sa gémmiñ wala boo commencé wax sax li lay li mu lay jéem a njëkk wàññee mooy mais pourquoi tu parles fort tu parles fort oh t'as pas besoin de lever la voix il te dira toujours ça parce qu'en fait dans sa tête l'Africain est bête et pour se faire entendre il crie comme un singe donc lui beaucoup ils ont ça dans la tête. Donc pour lui, dès qu'un Africain parle, il gueule. Tu vois Et puis, euh, euh, des fois, dans l'église africaine, ils sont là, au lieu d'avoir un peu de délicatesse, ils sont téléphone, ils Dans le métro, ils parlent fort et tout, machin. Tu vois Donc, avec le racisme euh, avec laquelle ils ont été éduqués justement par les philosophes des Lumières, hein, des fausses trucs et tout sur nous, ils sont dans leur tête, pour nous, ñom ils sont l'être euh, bi nga xamanteni Momo gën ci lu ah. ils y croient à fond xamuñu seen savent man waxna naa ñom ñoy kan fi ay live pour wax leen ñom ñoy kan fan nous juggé fan radical ma leen suwaay li ma wax ni du dañ euh, matul ma ci xam bu baax li wax ñi fi yag di nek wax tu vois donc du coup xamna ñom ñoy kan euh, euh, euh, dans leen jox secret bon ñuy wax la plupart tu parles fort tu parles fort pourquoi tu gueules pourquoi tu parles fort oh t'as pas besoin de parler fort pour te faire entendre tu peux baisser la voix s'il te plaît tu vois dis-le parce que pour nous, le nègre ne sait que s'exprimer que par des cris et donc des cris d'animaux des cris de singes hein, il faut qu'il fasse voilà le macaque pour se faire entendre. C'est ça qu'il y a dans leur tête. C'est pour ça qu'ils vous disent, vous parlez, tu parles fort et tout, pourquoi tu parles fort pour te faire entendre. Donc, soyez. le bout soutenir en compte. Sache-le que quand un gars essaie de te dire ça, c'est déjà, il essaie de te, calmer intellectuellement. Parce que quand tu entends ça, des fois, ça tendance à te, à te dire que tu t'as pas raison, c'est pour ça que tu gueules. Parce que si tu as raison et si tu es calme, tu t'as pas besoin de gueuler, tu t'as pas besoin de parler fort. Donc, soyez. Bo Bo bo woloué sa xam-xam mer ki nga mer do da ngay and ak tek ak ak tal parce que c'est un noble yow té un noble qui do moromam ci A ci B do moromam ak si je te promets gis nga sa peppu bi ak si wufa may muy taxaw sa kanam di di def comme niko américain di wax like you know he got something wala he knows something better than you wala he better than you xam nga muno ko may lolou boo koy may mu lay coob te loolu la def xam nga c'est ça en fait et ñoom xam nañu yeen yeenay kan motax ñu leni di tooñ di leen wax golo parce que xam ba ca wala euh, c'est celui qui dit qui est loolu la ñu wax c'est celui qui dit qui est ñom ñi leni wax golo ñom ñoo xam lan moy golo yaa ngi dégg c'est pour ça qu'il vous parce que ñom xam nañu ñom ñoy ñan

Euh, amuloo dara golo balaa maa dee ngeen wax foog ni ñu bëri nañu foog ne am barbe yi am am am am moustache am barbe yi moom mooy affaire bi kërëb kërëb affaire yi du demee noonu non nos ancêtres booy xool Osiris barbichette la yoroon comme sikki mu xam nga comme sikki mu bay all right barbe bi c'est pas pour nous du ñun du affaire bi barbe bi kërëb kërëb gars yi léegi dama gis sax négro yi dañ ko def à la mode pour topp noonu naaree la xaw ma pour je sais pas quoi vous êtes imberbe berbe leen karaw yéen sen yaram yi dafa liis te ma ay extraterrestre ngeen kenn xamul sax lu ngeen doon bu leen tuutal seen bopp gëm leen seen bopp ngir yàlla ak yonente bi voilà man wax l'ep amna am na yoo xam ne si delloo te awma defuma sujet de life, du am sens dafay mel ni damay aalu et je parle avec de l'émotion te indou indiwuma fi ah donc on maîtrise l'émotion ah du ñu émotion yi yóbbu ay niveau mais dem rek les live du début je vous l'ai dit quoi on naa leen ko ba tu vois donc euh, jàpp leen ci waa les grands scientifiques tubaab xanaa les grands scientifiques des grands Cheikh de barbe il était imberbe mon frère pour moi, c'est le plus grand scientifique des scientifiques quoi voilà donc seen barbe yi seen moustache yu ngand yi affaire yooyu amul solo gis nga euh, ah moo lay wan ni que génétiquement il y a quelque chose qui est pur en toi L'air là, len noir. on dit ouais mais les juifs ils disent pareil non non les juifs ils disent aussi qu'ils sont le peuple élu man je te parle pas de peuple élu man je te parle de génétiquement scientifiquement ce qui est factuel et que tu ne peux pas dénier Vous nous démontrez que laboratoire se sa tok direct deret ñu dugal ko jël toq deret yu juif boobu ngay wax ñu jël ko ñu seet xool génétiquement kan moo ci gën a nekk nit barke yonent bi laa lay wax ni wala barke sama yumbal baaba wala barke barke barke barke barke barke waaye loo bëgg ah dañuy gis ni yow mii yow yaa gën a nduroog li nga xamante ni moom mooy nit wala kii euh, moom nee na boppam nee na boppam mankind kind of man genre humain doy na sëkk loolu doy na misaal genre humain la wax te bu ma doon bu ma doon bu ma doon déglu ñenn ñi sax am na ay gars yu garaaw yu wax yu garaaw ay américains yu garaaw yu ma doon déglu yu ma xam yu ma yuy déglu yu may wax yu may waxtaanal yi wax wax yu garaaw yoo xam ne ñamee ma ko wax fii yoo xam ne ma koy téye pour sama bopp ah mais am na ci ma mosal leen ci rek am na ci ku ci dem ba ñëw wax ne ma ne ma carrément man man xam na ñu waxtaan ba waxtaan waxuma sax dañu waxtaan ba moom moom ñu daje ci benn point benn américain bu ñuul la ñu daje ci benn point ma ne ko ah lii mu ne ma woy man loolu tamit laa gis lii te loolu noonu noonu manako ne ah kon ñan ñoy ñan ñoy ki quoi mu ñi ñi xanaa ñële ka mu manako ñun kon ay ay lan la ñu mun a ñun on est des on habite à on habite à Sirius on habite dans la constellation constellation d'Orion ay ay ay ay ay mbindeef lañu ma ne ko wax non mu way man loolu la constaté manako mais c'est ce que j'avais envisagé de enfin c'est ce que j'avais dans la tête quoi mu mais oui manako kon ñi nek fi nasara ñu mu ñom ñom mom fi en fii fini hein, ni, fii Euh, enfin ñoom ñoo moom fii ñoom fii la ñu leen leen defaree maanaam ah, kon ñun defaruñ ñu mu ne non ñun ñun dañu xaw a ñun dañu xaw a kii quoi <laughs> <laughs> alors loolu moom j'ose même pas le dire fii pour pas heurter la sensibilité de certains en tout cas j'ai bien compris ce qu'il voulait dire soo déggee ma naan la ñun on n'est pas daté kenn mënul wax kañ lañ fi tak fii ci kaw suuf kañ lañ fi agsi nasaraan avec tout son matériel qu'il a il peut pas te le dire en plus de ça mënul defar ndox mun na muus ak mucc ba defar ndox amul xam-xam bi pour defar ndox même bu dee xam na li hydrogène mooy defar ndox mënu koo defar ndox mënu koo defar li gën a garaawati mooy mélanine xamul nuñ koy defaree dina ko jéem na ko jàng ba sonn xamul mélanine nan lañ koy defaree loolu missaal la ci biir missaal yoo xamante ni dafa dafa jéggi dayoo ba nit ku ñuul boo xamoon moom mooy kan dina xam ni àdduna bi amul luñ fi sàkk te seetu te demul ñu sàcc ko ci ay maamam amul luñ fi créé nasaraan bi amul lu fi créé te demul sàcc ko ci ay maamam il a fait que des découvertes mais il n'a pas inventé parce que l'invention a été faite en premier par tes ancêtres voilà tes ancêtres ont inventé les soucoupes volantes tes ancêtres ont inventé tout ce qui est matériel ba ça vole dans l'espace tes ancêtres ont été les premiers à le faire À lu ngeen quand tu sais que tu es tes ancêtres et j'ai fait un live où je l'expliquais scientifiquement dagal leen ko scientifiquement au niveau de l'ADN et des paires de bases et tout qui c'est qui a dans l'ADN lolu rek doyna le la pour nga mën a xam ni yow tu es un être ba nga xamanteni il est spécial te baña négliger sa bop foog ne yow ben doomu aada nga bo xamanteni day yeewu suba ndekki agni reer dem sawi tuddi nelaw c'est plus que ça et jamono ji ñu toll ni c'est l'âge de verso moy at bi nga xamanteni il faut que la connaissance revienne au peuple noir dafa jot ngeen jot ci sen bop te man je vous lâcherai pas ak ñeneen ñi ma àndal tant que jotu leen seen bopp voilà dafa jot ngeen xam ki ngeen doon xam li ngeen doon dégg nga pour mën a dominer àdduna bi dominer siècle bi ak yeneen siècle yi ñëw nasaraan bi jeexal na jamonoom jeex na c'est fini man maa signé la fin de nasaraan bi jeex na ñoom seen temps over jeex na game over nasaran bi tempsam jeexna motax ñuy def li ñuy def ñëpp di déployer sen force yi tubab bi français yi Sénégal Mali ak fenen fenen ñi ñuy yàq ñoom ñu yàq bi ñi yaq ni yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañu xam ni game is over sen temps jeexna légui ñuy profiter tant que africains ñi ngi nelaw xamaguñu sen bop xaaral ñu profiter jema jël maximum mi nga xamanteni mom lañu wara jël ma jeexalee fi moy xam ngeen lutax ñuy jël or bi ñuy jël xam ngeen lu tax jël or bi ñuy jël diko garder parce que or mom la bëggoon wax ñu live bi dernier passé mais xawmo ma vous êtes prêt à recevoir cette information gis nga or or or mbir la ba nga xamanteni dans la galaxie ak yeneen mbindeef yi nekk ci galaxie dañ koy échangeante foofu c'est une monnaie d'échange de góoma de ma waxaat ko mbindeef yi nga xamante ni ñoo nekk dans la galaxie dans d'autres univers ou d'autres planètes appelle-le comme tu veux mbindeef yooyu or monnaie d'échange la ak monnaie d'échange la manela or la ñuy jëflante là. bu ñaan ngay dégg sur les mythes sumériens ñu pour jël les les les les les les etc. cetera wax na lool xamna mu dégg lu muy or bo ñom parce que dañoo bëgg daw dañoo bëgg def ci ay dem dem dugg ci ay ay ay ay vaisseau wala xawma lan daw genn aduna bi bayiléen fi affaire bi affaire ñoo yaq sen kaw ba paré bayiléen ak ay xam-xam bu ba ba commencé di wu comme ñom ba commencé di def comme ah da ngeen dem ngeen tak fi yeen da ngeen dem moment parce que dafa am ay mindeef yo xamanteni dañ leen

Nous bris, ils commencent à devenir des nasaraan comme Franck France Fanon nous mu ko hein, peau noire masque blanc c'est exactement ce qui est en train de se passer la plupart sont en train de se nasaraniser. tout le monde est en train de se nasaraaniser gis nga lolu bu démé am gars ñëw pour jàppale pour sifay gars dañ leen dañ leen ci boolewaale sifay leen bu affaire yi di disparaître wala affaire yi di renouveler wat dañ leen ni renouveler ci mélange bi ngeen di bok rek bu ñu na leen jël ñenn ñi pour yóbbu leen ci yeneen i pour ñu mën fa dundé comme maya yi ngeen foog né ils ont disparu comme ça hein les maya ngeen foog né ils se sont éteints genre seen race mo mo jeex les maya ils se sont frayé un un portail wala un truc ba dem ci yeneen bërëb laa lay wax ni ça je vous le donne cadeau ils ne sont pas disparus euh, Non, certains ont pu partir. Les ancêtres, ou alors appelle-le comme tu veux, ils les ont pris et ils les ont amenés ailleurs. Beaucoup de peuples ont pu le faire, ils sont partis ailleurs. C'est encore de la folie, hein, tu vas me dire. Mais, mon frère, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il y a grave yéen rek Il euh, ñu a Star Wars euh, Star Trek ne vous avez rien à voir avec tout ça ça ne vous regarde pas waa ji nekk Sénégal toog ci pliant am di Star waa Sénégal ne cay nasaraan ak nasaran mo garaaw xoolal ma li rek cay ñom de comme ay jinne ñom li yalla mo leen ko may ndeysaan foog na li yëpp li utiliser ci télé bi li lay wan tous ces trucs là c'est eux quoi c'est c'est toi en fait ça vient de toi ça vient c'est ton yow la c'est ay xam-xam la c'est ay mam la toute cette technologie là c'est tes ancêtres et tout ça voilà la vérité voilà les trucs qui se passent voilà la limo am c'est pour quand ils vont s'enfuir qu'ils puissent avoir des monnaies d'échange ailleurs pourquoi ils vont ils font de la technologie pour aller euh, pour pour aller sur Mars voilà pour aller sur euh, sur d'autres planètes pourquoi ils vous disent qu'ils veulent aller euh, habiter sur Mars ils sont en train de faire des émissions pour pouvoir sélectionner des gens qui vont aller vivre dans Mars dans le futur pourquoi ils veulent aller sur Mars alors qu'ils n'ont même pas fini d'explorer la mer il la y a des coins qui ont été inexplorés dans la terre ils veulent déjà aller sur Mars à votre avis pourquoi parce qu'ils vont détruire la planète ils vont détruire ici ils vont empoisonner toute la planète c'est ce des parasites xam parasite lan un un truc il vient se coller sur toi pour pouvoir se vivre de toi c'est ça qu'ils font ils ont rien ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont rien du tout. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont pris chez vous. Les plus nous am ci yéen lañ ko histoire amuñu te kenn xamul fan la ñu soqeekoo nous ci de bi dem ci de que ne fii yi si la ñuy nous lu ci ay gorot ci ay gorot wax les montagnes du Caucase tuba bi ma ni ma wax naa ma ne ma mais man je suis un locoderme je suis un caucasien ma ne ko da ngay duul doo caucasien xam nga lu tax ngeen baal ma ci saaga bi lu tax ma ne ko doo caucasien ma ne ko caucasien mooy ku jóge montagne du Caucase ndax montagne du Caucase nga jóge mu ne ma déedéet man France sama maam fii ma ne ko kon doo caucasien mu ne ma kon lan laa ma ne ko t'es un négro je vais t'appeler mon frère mu non mais tu délires ma ne ko ma ne eh t'es un négro tu vois t'es tu es un métissé allez yow allez amoo sax race allez demal demal demal demal toogee ne c'est ça la vérité Bon ma maintenant quand tu es blond, blond es blond aux yeux bleus tu viens du montagne du Caucase tu dois être blond aux yeux bleus d'accord parce que quand un métis là il naît entre un noir et un blanc le blanc il va pas l'appeler un blanc hein, il va dire que c'est un noir ne jouons pas avec les mots ne soyons pas dans la sémantique Dans hein. l'air, leer tu es ñëwee nga ma blond aux yeux bleus ma tu tu t'es brun ses yeux ils sont verts ou tes yeux ils sont marron ma xool tu bu baax ma gis tes yeux tu es ne toi tu du nègre en toi toi toi tu es un mulâtre vas-y va là-bas tu n'es pas un caucasien Caucasien de caucasien blond aux yeux bleus un caucasien véritable il est blond aux yeux bleus et il vient des montagnes du Caucase autrement si tu viens pas des montagnes du Caucase viens pas en face de moi me dire que tu es un caucasien es un négro es un petit blanc là Tu un un mulâtre Tu négro un mulâtre d'accord donc tu es là-bas là c'est tout ce que je vois donc faut pas qu'ils jouent dans vos esprits ils sont ceux qui viennent ah, sinon je vais être émotif oh les gars je vais arrêter. Je vais m'arrêter. <laughs> je vais m'arrêter sinon. On dit le gars, il est fou là aujourd'hui, il a pété le pont. Parce que Galawa de quoi. Donc, euh, anyway, j'espère que vous avez compris quoi. Parce que ça fait un moment qu'on fait les lives et qu'on explique des choses. Et puis, euh, j'ai l'impression des fois que les gars, ils retiennent pas quoi. <laughs> Femme, mère. Femme, qu'est-ce que c'est? Quoi. Pour me gagner bagage. un gars, quoi. You know. <laughs> su ma su ma ni da aalu quoi te aalu bi laay bañ quoi démb sama sama mbokk séeréer daf ma ne maat da aalu nag da ngaa gëj a aalu il faut nga aalu pour mu neex <laughs> non wala ko naa bàyyi noonu quoi tu vois donc euh, mooy loolu ñoom ñëpp ay mulâtre lañ ñu waaye ñoom ñëpp ay mulâtre lañ boo man daal man daal boo montagne du Caucase blond aux yeux bleus ne me dis caucasien waaw ah, caucasien hein, moi ku jógee montagne du Caucase le mot le dit lui-même donc mon am en tubaab bu blanc brun blond euh, maanaam euh, avec les cheveux châtains ou xaw ma nan ak nan ñëw oui euh, je suis d'origine caucasienne Doule, da ngay fen waxoo dëgg xamuloo sa bopp te da ngeen tàmm di yëkkati seen bopp di ko teg fu ngeen nekkul voilà c'est les gens de l'ouest là les pays de l'est là qui sont là-bas là les blonds là aux yeux bleus là ñooñu ñooy tubaab pire yi boo leen xoolee rek xam ko voilà pas les les les les les faux gars là c'est machin. Donc, faut les, faut les, faut les. Ouais, oui. pire ils viennent de Mongolie c'est pire c'est pire leur truc est pire leur histoire est vraiment vraiment aïe aïe aïe c'est vraiment un truc de fou quoi Manela il y a du porc dedans il y a du chien dedans il y a du singe dedans il y a du porc Manela, il y a du singe il y a du chien il y a du chien il y a du porc il y a du singe dedans génétiquement parlant voilà loolu moom après junj doyna borom xel loolu demal xol après c'est pas du racisme wala autre chose c'est c'est c'est c'est c'est génétique observe xol len déjà xol len dang leni xol bo paré bo paree bu la xol bi doyul nga dem nga def say recherche bu la doyul nga dem laaj ay médecins nga dem def sa ay recherche génétique et puis tu vois wala nga jël sa livre biologie nga lire di nga gis lu bari tu verras léegi li ma lay wax nii am nañu xaj am nañu golo am nañu poox voilà maa ko wax so dafa jot quoi dafa jot ngeen jot seen bopp ñu wax leen dëgg bi maintenant y a plus de ñuy raay dans le sens des poils pour bañ a choquer vos vos vos mœurs ah maintenant faut vous dire les choses crûment mu dal ngeen xam ko mu dugg ngeen enregistré ko bu ngeen ko bëggee rejeté ngeen rejeté ko su ngeen ko bëggee dugal ba seen mélanine accepté ko ngeen accepté ko mu yee seen glande pineal. voilà comme ça c'est fait mais il faut vous dire les choses direct parce que 2019 le temps n'est plus peut-être l'année prochaine Il n'y a plus on n'attend plus rien dafa jot it's now le game over for the nasaraan the time is over game is over like I said jeex tac. temps time is now maintenant voilà jeex tac. C'est mon gars je vous tegal je générique malgré tout nag tout ce que je di remercier Fadjalo, Kanan Sow Général Mahou di remercier Lika Keita Jazz Johannes pour ta participation encore Geloar, Mangle big up Neifa qui est là et tous les gens qui sont là aussi Kanan Ornako, euh, ko le big up et tout Kodo euh, Ardo Faye ma l'élève la plus assidue comme numéro correct de la classe hein? yéen ñëpp Général Mahou euh, tout le monde tout le monde tout le monde ça Mérita le grand ça ma lay Barbara, bu baax remercier c'est une présence c'est un Jazz Riff de le remercier Ndaifa, big up yourself euh, tout le monde tout le monde tout le monde maa big up Mangleni, big up ni fi jaar yëpp machala Johannes machala marginal mécontent Serigne Fallou euh, Mbake, maa ngi lay Fallou de le remercier c'est un TY, et puis Serigne Fallou vous l'avez fait nous moi, il est affiché ah Serigne Fallou moom moy def affiche yi moy defal affiche tous les jeudis di ci ray bopam ni mako defal tous les jours te di ci tayi ah, di le remercier beaucoup euh, di len sante di len geureum di len jox dajé jeudi prochain ñu gëna a affaire bi na contacter Guelwaar mu jox ma contact yeneen nit di leen déggoo indi leen sujet bu dal jeudi affaire yi gëna bax gëna boy ñu gëna a niveau bi voilà yéena ma gëna xam big up big up big up big up di len remercier tout le monde tout le monde tout le monde. Yeah. Salute, yo. Let me beat my drum in a Babylon and I am African. Dain Diouf. Merci beaucoup. À jeudi prochain, ce gars. Dain Diouf. Merci beaucoup.